ta maintenant. Ladies Vibe. Ladies Vibe. Sur Vibe Radio. Le nouveau Vibe. Ladies Vibe. Ladies Vibe. Gaël Mongo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ladies Vibe, l'émission 100% féminine de Vibe Radio. Alors aujourd'hui c'est jeudi, les Yai prennent le contrôle de Ladies Vibe comme on l'a annoncé depuis la semaine dernière. La communauté Oh, plus de 2000 membres, nous a inspiré d'ailleurs cette question qui nous cause tant de soucis, c'est le choix de la bonne nounou. Voilà un numéro, celui du serveur, c'est le 88 628 7878 si vous voulez participer à l'émission mais aussi sur la page Facebook de la radio. Nous sommes ensemble pour 3 heures d'actu féminine en musique entre mamans. C'est Ladies Vibe, ça commence maintenant. On écoute Yemi Alade, Inyanya, Olamide, Techno, c'est les bobos. Et ce titre que je dédie d'ailleurs à toutes les mamans qui nous écoutent aujourd'hui, c'est Mama Oyoyo sur Vibe Radio. Everything for jeune chanteuse euh, Abiba avec le titre Sama Moder sur Radio. Voilà, une autre chanson pour vous, les mamans. Aujourd'hui, c'est votre grand rendez-vous. C'est l'occasion de prendre la parole, c'est l'occasion de parler de vos préoccupations. Et aujourd'hui, on s'intéresse particulièrement à la nounou, le rapport avec la nounou. Euh, c'est l'actu du jour. Euh, le numéro auquel, sur lequel vous pouvez appeler pour participer à l'émission est le 88 628 78 78. Je vous donne tous les détails donc de notre débat d'aujourd'hui dans quelques instants. Sachez aussi que la compétition, le nouveau son à haut officiellement démarré le lundi 18 avril et va se poursuivre jusqu'au 14 mai. 32 artistes sont sélectionnés sur une centaine d'inscrits dans, deux catégories, le chant et le rap. Et donc, euh, euh, ils sont en liste déjà les premiers gagnants qui sont connus. Il s'agit de Rapsod et Ardo pour le rap et Aubrey Daman, Samba pour le chant. Bravo à tous les quatre en tout cas. Prochaine étape de la compétition, c'est le lundi 25 avril en direct à 20h dans le Talrec Show sur Vibe Radio. Vous pouvez continuer à nous écouter sur son 2.3, sur l'application, le net aussi pour être informé de l'évolution de la compétition. Et je rappelle que chaque gagnant pour euh, chaque catégorie, que ce soit le chant ou le rap, remporte la somme de 1 million de francs CFA et participe à l'album qui sera produit par Vibe Radio. On va continuer avec un peu de son avant le sommaire. C'est Austin Mahone et le titre Put It On Me sur Vibe Radio. Vibe Radio. your lies got you fed up. Fed up. Time to cross them out like the sign on Chevy. Me and you in the coop, I feel like all leather. I'm bringing sand to the beach cause my sand better. Your ex trying to jump cause we pull up on floss. Last time somebody jump, I had Chris get crossed. I'm kinda scared to have it. I be trying to get the number and forget I have it. That's a shame, I don't wanna do the games. And you the one, I couldn't call you the main. 9h41 vous êtes bien dans les 10 Vibes. Aujourd'hui, c'est le grand rendez-vous des Yai comme on vous l'a promis, je suis en compagnie de Seinabou. Tiens, bonjour Seinabou. Bonjour Gaëlle. Ça va bien Ça va bien et toi Ça va. Alors, je rappelle que tu es l'administratrice du groupe Entre Yaï et les YA sur Facebook, une communauté qui a commencé donc sur Facebook et qui a grandi aujourd'hui, plus presque 3000 membres hein, aujourd'hui. Hein. Oui, oui, bientôt. Ouais, bientôt 3000 membres, tout à fait. Alors aujourd'hui, on va parler de la nounou. Voilà, on l'a annoncé comment choisir sa nounou, quels sont les problèmes qu'on rencontre souvent, pourquoi d'ailleurs on rencontre ces problèmes-là. Euh, voilà, euh, vous pouvez aussi nous raconter vos expériences parce que voilà, c'est l'occasion d'en parler. Surtout, euh, on lance un appel aux Yai qui nous écoutent. C'est l'occasion de parler de vos, toutes vos préoccupations concernant la nounou. On va également parler de cadre légal. On va ici exposer aussi l'avis des spécialistes, sociologues sur la question. Et puis, si vous avez des solutions aussi pour comment trouver la bonne nous comment avoir une relation saine avec cette personne-là qui fait quand même finalement partie quelque part de notre famille. Vous pouvez donc éclairer celles qui pensent que c'est un casse-tête et trouver ensemble des solutions. le numéro à <laughs> appeler 88 628 7878. Voilà, donc on salue au passage toutes les mamans qui nous écoutent, en particulier les Yai, la communauté les Yai sur Facebook. Alors, on, aura au téléphone aussi une nounou d'ailleurs mm. qui fait ce métier depuis 30 ans. Hein. Oui, oui, bien sûr. Alors, elle a décidé euh, de parler dans l'anonymat. On va l'appeler Tata Nounou. Tata Nounou, c'est très très bien. Non, non, elle va, elle va venir euh, partager justement cette longue expérience et mhm. effectivement donner les motivations que, pour lesquelles elle a commencé à travailler, à, exercer dans ce métier. Mhm. Et effectivement, faire, un... Euh, parce qu'aujourd'hui quand même, la parole euh, des, aînés est importante pour nous. Mhm. Et ce serait intéressant vraiment d'avoir son point de vue en tant que tata nounou et ce presque mamie, on va dire. Oui, c'est tout à fait, tout à fait. Alors n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous êtes nounou aussi, n'hésitez surtout pas à appeler ce numéro 88 628 7878. Parlez-nous de vos préoccupations. Si ça se passe bien, racontez-nous comment vous faites justement. On, on en parle, c'est le débat du jour et n'oubliez pas de nous écrire sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Vibe Radio. Donnez votre avis aussi. On se retrouve euh, après ce son euh, pour quelques news et potins de maman. Hein. On va écouter Eric Hassel, le titre No Words. seule avec le titre No Words. Je salue au passage quelques mamans. Hein. On va faire un petit coucou à quelques mamans qui nous suivent <laughs> régulièrement, comme Paola Cassé, Mam Amindour Taylor aussi, qui passe régulièrement aussi dans l'émission. te fait un coucou. <laughs> Amir, Deas Toussek, Khan aussi qui nous suit régulièrement. Mélanie, SD, Vénus Saraïdara. Ah oui, oui, oui notre euh, Vénus euh, nationale. Oui, une yaï quand même qui est très active <laughs> sur, euh, dans le groupe, tout à fait. Je salue également Mylène Gomez d'Acosta. Je salue Aïda Ketagay aussi. Béanian, Nafngoy, Aminata Ndiaye Voilà. Zubita, Zubida Fall aussi. Ah, une maman très active <laughs> sur les réseaux sociaux. Alors, on va passer aux news et euh, de maman et on va s'intéresser aux pleurs de bébé. Alors les pleurs de bébé, tu sais que en général on dit que lorsqu'un bébé pleure, il faut le laisser pleurer hein, euh, parce que il risque d'être euh, dépendant, etc., etc. Donc ça en lui général, fait les cordes vocales. Voilà, <laughs> ça, lui fait les cordes vocales. C'est bon pour les, poumons. Voilà, on nous dit des tas de choses pour les laisser pleurer, alors que c'est quand même dur pour nous. Mm. C'est dur d'ailleurs pour tout le monde. Hein, c'est très difficile. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé parce que on nous dit laissez-le pleurer au moins 15 minutes, il va dormir euh, d'épuisement. tout, à fait. Et vraiment, euh, regarder un bébé pleurer en fixant une montre en face de vous, c'est juste, euh, c'est très compliqué. Voilà, voilà. Une personne qui pleure, c'est quand même synonyme de tristesse, de voilà, de plein de choses. Une minute, c'est très long. c'est très très long, et <laughs> surtout les pleurs de bébé. Alors, voilà une étude qui va venir peut-être nous déculpabiliser un tout petit peu lorsqu'on a, on n'en peut pas, <laughs> on ne peut pas du tout euh, supporter ces pleurs et on, on les prend rapidement dans nos bras. C'est une étude réalisée aux États-Unis par des scientifiques de l'université Notre-Dame qui démontre aujourd'hui que laisser pleurer en fait son bébé aurait des conséquences négatives pour sa vie future. Voilà, négatives. Donc en ah fait, ce n'est pas du tout une bonne idée. Ça pourrait même toucher son système nerveux. En fait, euh, cette technique-là où on doit laisser le bébé pleurer quelques minutes, en fait, selon eux, eh bien, ça ne marche pas comme ça. Euh, l'étude dit en fait que lorsqu'un bébé pleure sans être consolé, son stress augmente. Voilà. Il est encore plus stressé parce qu'il ne comprend pas pourquoi on ne vient pas essayer de résoudre son problème. Parce que le pleur est quand même synonyme de ben, j'ai un problème, j'ai ma couche qui est sale, j'ai faim, voilà, j'ai plein de choses, je n'arrive pas à dormir. Donc c'est un message qui nous passe et c'est un message négatif normalement. Alors lorsqu'on ne vient pas le consoler, ben, son stress augmente. Oui, oui <laughs> en fait, c'est vraiment son seul moyen d'alerte. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on conseille euh, vivement en fait de d'abord vérifier toutes ces choses-là. Mhm. Est-ce que la couche n'est pas pleine Est-ce qu'il euh, n'a pas faim mhm. Est-ce que c'est pas l'heure de faire dodo Est-ce mhm. qu'il a roté correctement, etc. Ou peut-être qu'il a juste besoin d'affection aussi. Oui, hein, voilà. voilà. Après, c'est <laughs> sûr que par contre, il faut trouver le juste C'est toujours un message qu'il hmm. essaie de faire passer. Alors, on dit que lorsque ce stress augmente, eh bien, il endommage son système nerveux central et donc ça réduit aussi son, sa capacité à apprendre. Et donc, euh, les bébés n'ont aussi aucune notion du temps. Donc, ils se rendent pas du tout compte qu'ils ont pleuré une heure ou dix minutes, ils ne se rendent pas compte. Donc, en fait, la théorie selon laquelle il faut le laisser pleurer 15 minutes, ben, en fait, ils n'ont pas la notion du temps. Donc, peut-être que pour eux, ils ont pleuré toute l'éternité, quoi, tu vois. Donc, <laughs> ils n'en vont tirer aucune conclusion. Ils ne vont pas se dire euh, bon, j'ai quand même pleuré une heure, il faut que je m'endorme là, ça suffit. <laughs> Non, non, non, ça marche pas. Non, sinon comme ils tombent juste de fatigue. Et <laughs> voilà, c'est la fatigue qui les fait dormir, mais pas du tout la conclusion que bon, <laughs> apparemment on m'écoute pas. Bon ben je vais dormir, ça marche pas comme ça. Ah bah, Donc m'écoute pas. Je vais encore continuer. Bon, euh, voilà. minutes encore. ça. Et donc, d'après l'étude, laisser crier son bébé peut le traumatiser en fait. Ça peut même euh, créer vraiment de conséquences sur sa vie future, des troubles de sommeil, de l'anxiété, des dépendances, des symptômes dépressifs, voilà. Donc ah oui, ça va loin quand même. Oui, ça va ça va quand ah même loin. Et en fait, ils ont testé euh, cette étude sur 600 personnes adultes qui elles ont été cajolées, voilà, consolées pendant euh, euh, leur enfance, surtout lorsqu'ils étaient bébés. Et on s'est rendu compte que c'est des personnes qui, ne, qui sont en meilleure santé, qui ne sont pas dépressives, qui sont beaucoup plus empathiques et plus productives. C'est-à-dire qu'ils ont observé des, des adultes qu'on n'a pas laissé pleurer. Voilà, bébés. voilà, voilà, voilà. Oh, <laughs> c'est ça. On a dû demander aux parents, je sais pas comment ils s'y sont oui, pris. Oui, lorsqu'ils pleuraient, qu'est-ce que vous faisiez Ah non, moi je prenais tout de suite dans mes bras. Voilà. Et on a, ils, ont ils, en ont, conclu effectivement que ces personnes-là, en général, sont beaucoup plus productives, euh, beaucoup plus de meilleure santé, etc. Et ont une bonne santé mentale, contrairement à vos personnes qu'on a laissées pleurer. Donc, Conclusion Conclusion, on ah. va quand même faire attention à ça. <laughs> on ne les laisse pas pleurer pour rien, en tout cas. Oui. En tout cas, toujours vérifier si toujours tout va bien. Toujours chercher à savoir quelle est la source des, pleurs. C'est sûr. Mais après, il y, a des enfants qui sont euh, naturellement beaucoup plus nerveux que les autres. Hein. Oui, aussi, euh, aussi. moi, à chaque fois, je disais à certaines copines, je te déteste. Euh, ton bébé, il dort dès que tu sors de la maternité. Il dort, il fait ses <laughs> nuits. C'est horrible. Uh-huh, uh-huh. donc, ça dépend vraiment. Je pense que c'est mm-hmm. très lié à, la personnalité, au oui, caractère de chaque enfant. Oui, C'est sûr que chaque bébé né avec son caractère, mais même cette nervosité Mm. est créée par quelque chose qu'il faut essayer de comprendre avant tout. Ah, moi, j'ai pas trouvé hein, à l'époque, hein, c'était compliqué. <laughs> je me disais, mais pourquoi il pleure <laughs> Pourquoi il pleure Eh bien, tu le prends dans tes bras, tu poses pas de questions. Voilà. C'est la conclusion. Donc, ne laissez pas pleurer euh, vos bébés pour rien. Non, non, c'est très difficile. C'était la première news du jour. On écoute Martin Garrix, John et Michel avec le titre Now That I Found You sur 102.3. Flashback to the time in your toujours en compagnie de Seina Boutiam des Yai, euh, le groupe Yai euh, sur Facebook. Entre Yai, on fait d'ailleurs un petit coucou. Un autre coucou, hein alors, d'abord, je tiens quand même à faire un coucou euh, spécial à notre first tata, oui. Soukaina, parce qu'elle a pour l'habitude de dire Mais non, vous parlez que des trucs de Yaya, moi je suis une tata. J'ai dit Mais oh. tout le monde éduque les enfants au bah Sénégal, vraiment. Donc elle est avec nous depuis le début. Je lui fais un, vraiment un coucou, un bisou. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on serait sans des tatas hein? ah, Exactement. Les tatas, c'est <laughs> ben, la maman sympa qu'on on ne peut pas être tout le temps. exactement, exactement. Mais euh, voilà, je passe aussi un coucou à Jainaba, à Berry, euh, à, à Jainaba euh, voilà, à, toutes les filles. Je ne peux pas toutes les citer, elles sont très euh, bah ouais, oui, quand même, 3000 membres, presque 3000 membres, c'est sûr euh, que. Mais en tout cas, je, les remercie vraiment de leur engagement mhm. et de vraiment faire ce que d'être euh, toujours là, en fait, mhm. derrière euh, ce, ce, beau projet qu'on est en train de, de, monter. Tout à fait. Mhm. Alors, sachez qu'aujourd'hui, c'est votre grand rendez-vous, hein, le rendez-vous des mamans, que, vous fassiez partie du groupe des Yai ou pas d'ailleurs. C'est l'occasion de parler de vos préoccupations de maman. Aujourd'hui, on s'intéresse à la nounou. La nounou, celle qui garde les enfants, parfois aussi s'occupe de la maison, la plupart du temps. Et donc, euh, comment vous la choisissez Quelles sont les différentes préoccupations que vous avez Quels sont les problèmes que vous rencontrez Etc. etc. Si vous êtes nounou aussi, n'hésitez surtout pas à participer à l'émission. Demandez à votre patronne, par exemple, hein, d'appeler ou euh, de vous <laughs> inscrire sur Facebook ou de d'écrire pour vous comme vous voulez. Euh, en tout cas, essayez de, de nous parler aussi de vos préoccupations, comment ça se passe ce métier, est-ce qu'il est difficile ou pas Parce que c'est vrai que faut aussi qu'on essaye de se mettre à leur place, pour savoir comment est-ce qu'elles le vivent en fait. Mhm. On continue avec le news, les potins. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux enfants précoces. Alors, les enfants précoces, <laughs> euh, comment est-ce qu'on les reconnaît C'est vrai que lorsqu'on a un enfant qui est un peu sop, tu vois, euh, qui est curieux, qui parle tout le temps, qui euh, ne dort presque pas, voilà, on se dit est-ce qu'il n'est pas précoce Et alors il y a souvent un amalgame entre l'enfant précoce, il est éveillé ou plutôt surdoué. Alors pour éviter l'amalgame l'amalgame aujourd'hui. Les spécialistes de, l'enfance euh, parlent plutôt de enfants intellectuellement précoces ou à haut <laughs> potentiel. Voilà, c'est une façon de dire voilà, c'est une plus plus plus euh, et, en fait, ils nous expliquent que un enfant en général précoce, c'est vraiment un enfant dont on a dépisté, dépisté qu'il a un QI, un quotient intellectuel élevé, donc supérieur à la moyenne qui est donc euh, égale ou supérieure à 130. Et donc, euh, comment est-ce qu'on distingue un enfant précoce Parce qu'on n'a pas tous euh, la, possibilité de, de, mesurer le quotient intellectuel de nos enfants. en fait, les enfants euh, précoces sont souvent un peu plus donc ils ont une capacité de mémorisation mm. plus voilà mm. ils, n'oublient presque rien c'est pas si tu as remarqué c'est pas si tu as déjà été en phase d'enfant mm, comme ça qui n'oublie rien mais des choses à, leur âge quand même euh, qui sont étonnantes. Qui n'oublient rien ou euh, qui, abordent des sujets mhm. avec un, point de vue euh, <laughs> complètement pas de leur âge. Voilà. Et c'est juste déstabilisant. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont vraiment comme ça. Moi, j'en connais un mhm. que je ne citerai pas, mhm. peut-être que cela m'écoute. <laughs> <laughs> Mais oui, en fait, cet enfant-là, en fait, a une perspicacité en fait voilà, dans tellement euh, perspicace te sort des réflexions il te sort des réflexions ça, tout le monde le regarde et dit mais on peut rien lui dire en <laughs> fait. Voilà. En général, ils sont très curieux aussi. Ils sont très curieux, mais après aussi, il y a aussi euh, la, forme où ils sont très introvertis mm-hmm. parce parce qu'ils sont mm-hmm. pas compris parce qu'ils comprennent tellement vite les choses qu'ils mhm. s'ennuient. Mhm. Donc, effectivement, bon, il faut vraiment être très euh, observateur. Euh, oui, voilà. Et, et, pouvoir déceler tous ces, euh, ces signaux-là. Voilà. Alors, l'enfant précoce aussi n'a pas forcément de milieu, je veux dire, que ce soit dans un milieu plus modeste, dans un milieu plus, plus on, va, dire, un peu plus financièrement, plus, oui, parce élevé. On, est tous avec un capital. Voilà. notre capital, on va dire, un intellectuels déjà là, nos mhm. neurones, ils sont tous là. Après, mhm effectivement, tout, tout dépend de euh, ce qu'on en fait de ce mhm. capital-là. Mhm. Mais il y a quand même un, un, capital dès la naissance qui est mhm. un peu génétique. Donc, on avec voilà. ça. On n'est pas tous euh, logés à la même enseigne, hein, n'est-ce Tout à fait. Alors, ces enfants-là, en général, oui, c'est vrai qu'ils étonnent. Ils ont des réflexions, ils ont un regard pointu quand même sur le monde. Ils ont une façon d'analyser les situations qui, franchement, étonnent pour leur âge. Parfois même plus que des adultes. Ils s'intéressent ils parfois à des choses très recherchées, des choses que les enfants ne s'intéressent pas du tout. Et donc, euh, et il y a aussi une autre singularité, c'est que c'est des enfants en général qui dorment très peu ah mal, voilà. Ah <laughs> je ne sais pas si c'est de la curiosité qui fait ça, mais euh, il y, a aussi cette caractéristique-là, souvent en, tout cas. Et puis, donc, euh, et l'autre chose aussi à savoir, c'est que l'enfant précoce n'est pas forcément doué à l'école. Hein. Euh, il y a des enfants qui sont doués pour les études. C'est d'ailleurs ça qui fait que souvent, mhm. on, les remarque, en fait, mhm. et, quand on prend le temps justement d'éduquer, enfin, de, de, d'étudier leur comportement, etc., mhm. et leurs attitudes, on se mhm. rend compte que finalement, en fait, il est très intelligent, c'est juste qu'il s'ennuie. Il s'ennuie tout simplement. Donc, du coup, il ne fait pas d'efforts. Voilà. Et il a de mauvaises notes euh, et on a tendance à le confondre avec mhm. un mauvais élève, alors que non. Alors que pas du tout. Alors, il s'ennuie aussi parce qu'ils ne réfléchissent pas du tout comme la plupart des gens. Mm. Ils ont leur, façon de, de, réfléchir qui n'est pas peut-être adaptée mm. un système, on va dire, éducatif euh, normal. Voilà pourquoi d'ailleurs beaucoup euh, de spécialistes en conseil de leur faire suivre une éducation vraiment euh, euh, particulière qui n'a rien à voir avec le système normal, en tout cas classique. Oui, parce qu'ils ont besoin de, mhm. stimulation euh, mhm. effectivement, parce que la stimulation qu'on leur propose dans le système classique de l'école, etc. Mhm. Bon, et peut-être que justement, ils ont déjà dépassé ce niveau-là. Mhm. Voilà. Tout à fait. Mm. Donc voilà, donc il faut donc s'intéresser à eux et vraiment une scolarité adaptée à leur haut potentiel, comme on les appelle. Voilà. Et puis, euh, parfois, il y a un, un écart aussi euh, entre le comportement euh, de l'enfant et son niveau intellectuel. Il peut être vraiment avoir un niveau intellectuel très haut et avoir un comportement asocial. Ça aussi, mm. on le remarque dans les enfants, chez les enfants précoces. Donc, il faut vraiment faire attention particulièrement à ces enfants-là. Si votre enfant est dernier de la classe, il n'est peut-être pas bête. <laughs> il est peut-être plus intelligent que tout le monde. <laughs> C'est juste qu'il n'est peut-être pas au bon endroit, justement, pour utiliser, qu'on utilise son potentiel comme il le devrait. Oui, vraiment. Voilà, c'était l'autre news du jour. Les enfants précoces, comment les reconnaître On va écouter ce son de Maître Gims et la chanteuse australienne Sia, Je te pardonne. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé, repoussé. souffrais, je souffrais, mais t'as laissé ton odeur sur les bras, sur les bras. Je donnerai tout pour être 21 minutes, c'est le grand rendez-vous des Yai sur Vibe Radio. Aujourd'hui, on parle de la nounou. Je suis en compagnie de Seinabou Tiam, mais aussi de Rabia Diallo. Bonjour Rabia. <laughs> Bonjour Gaëlle, voilà. ça va, tu vas bien <laughs> Bonjour ça Alors vous connaissez certainement Rabia, elle est dans le 6-9 tous les jeudis pour euh, la chronique Jeudi lis. Oui, c'est ça. Voilà, et euh, tu es aussi membre de la communauté, les Yai sur Facebook. Et donc aujourd'hui, on s'intéresse aux nounous, on partage. Et donc cette communauté, en fait, depuis le départ, partage des préoccupations euh, du quotidien des mamans, c'est euh, nabo Oui, tout à fait. C'est vraiment l'essence euh, de ce groupe-là. C'est que, effectivement, individuellement, on a plein de problèmes, mais ensemble, on peut trouver vraiment plein de solutions. Et c'est vraiment ce qui se passe dans ce groupe-là. C'est que on apporte des solutions à chacune, à une autre maman, parce que, comme j'aime dire, on a toujours besoin d'une autre maman. Mhm. Mm. Voilà. Et vous organisez des tas d'activités d'ailleurs ensemble parce que vous avez réussi à, à passer euh, donc des réseaux sociaux à la vraie vie, à <laughs> c'est une très, très bonne chose. Oui, oui, mettre vraiment des, des visages sur ces mhm. pseudos, mm. sur ces images de profil mhm. et, et, nous dire qu'en fait, euh, on est, même si on est sur les réseaux sociaux, on, la vraie vie, elle, continue et on est sur les réseaux sociaux pour justement améliorer notre quotidien dans la, enfin, tous les jours. Et donc, euh, on fait un certain nombre d'événements, en, fonction justement des besoins de cette communauté-là, mhm. on, organise des choses, euh, voilà, c'est des after-work, c'est des brunchs. Et là, notamment, on est en train de faire un, challenge parce que Léa se plaignait d'avoir euh, une ceinture abdominale un peu trop Flasque. Ah oui, ouais, c'est le problème, oui, effectivement. <laughs> Donc, on leur a proposé un challenge sportif justement pour, euh, une remise en forme qui va durer pendant 11 euh, semaines. Oui. On est déjà à mi-chemin, là. On a déjà fait 6 semaines. Ah, donc elles sont super courage, motivées, courage, courage. Super motivées. <laughs> et on va clôturer tout ça par une journée, justement, qu'on appelle les Olympiades. Les Olympiades. Et ce sera la deuxième édition cette année. Très bien. Mm-hmm. C'est le 28 mai prochain. C'est le 28 mai prochain. D'accord. Euh, voilà. Il y a l'événement sur Facebook, donc il faut juste suivre l'événement pour avoir euh, justement les mises à jour et notamment où ça va se passer. D'accord. Alors si on veut participer aux Olympiades ou si on a carrément envie de faire partie du groupe des Yai, qu'est-ce qu'il faut faire Alors le groupe s'appelle Entre Yai. Mm-hmm. Il faut euh, justement demander à adhérer au groupe. Bon, après, on a un système de fonctionnement qui veut qu'on fasse intégrer les personnes par mariage mhm. justement, effectivement, pour toujours garder cette, euh, euh, comment dire... Euh, ce côté familial. Ce côté familial, et mhm. puis que, les gens entrent par connaissance, en mhm. fait, finalement, et savoir à peu près, du coup, qui entre Mm. Et voilà. Mm-hmm. Et euh, donc, on en fait régulièrement quand même. Euh, on fait des sessions de recrutement. <laughs> Carrément, hein Oui. Sérieux, Non, hein. non, parce qu'après, effectivement, ça sert à rien de rassembler des personnes si mm-hmm. on ne peut pas s'occuper d'eux. Oui. Donc mhm. là, pour l'instant, on est presque 3 000. Donc mhm. le jour où on sera 5 000, il faut qu'on soit capable aussi de s'occuper de 5 000 personnes. Oui, tout à fait. Donc c'est juste pour ça, en fait. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle de notre rapport à la nounou. Euh, la nounou, on a tous eu euh, une nounou donc, euh, qui garde nos enfants. on a tous une peut-être été gardés par une nounou. Donc on connaît très bien cette personne-là. Une personne qui garde nos enfants. Mais si je vous demandais aujourd'hui de me définir, pour vous, c'est quoi une nounou Vous me diriez quoi, Rabia moi, pour moi, c'est une personne qui s'occupe euh, principalement euh, des enfants quand nous, on n'est pas là, quand on est absent ou quand on est occupé. Mhm. Voilà, vraiment. Mais moi, principalement, c'est des enfants. Et en plus, si ça, y a des petites tâches euh, secondaires à faire par-ci, par-là, mhm. qu'elle peut s'en occuper. Mais vraiment, une personne qui serait là que pour pour vous seconder en fait. Euh, voilà. D'accord. Donc son rôle c'est vraiment de seconder. Euh, donc en général, c'est quand on a une maman débordée par exemple, mm. on, décide de, prendre euh, donc les services d'une nounou pour faire un peu ce qu'on ne peut pas faire parce qu'on peut pas tout faire. Non, c'est juste que en fait aujourd'hui, si on est une femme active et qu'on travaille, mm-hmm bon, il y a, y a, des moments où on n'est pas chez nous et que les enfants ont soit fini l'école, etc. Mhm. Donc pour moi, en fait, c'est avoir une personne de, de confiance mhm. d'abord, mhm. puisque effectivement, son rôle, c'est de nous seconder. C'est comme si aujourd'hui, vous travaillez et que vous cherchez une assistante. Euh, voilà, quand vous cherchez une assistante, vous cherchez quelqu'un qui soit capable de faire ce que vous faites pour vos enfants quand mhm. vous n'êtes pas là. Aussi bien que vous. Aussi bien que mhm. vous et avec la même implication. Mhm. Donc c'est vrai que c'est bon, c'est compliqué parce que bon, le rôle, on va dire le lien qui est lien maternel entre un enfant et et, ses enfants euh, est différent peut-être de la nounou, etc. Mais c'est là où en fait se trouve tout l'enjeu de la professionnalisation justement de ce métier. Mhm. Alors donc le profil en tout cas de la nounou, c'est vraiment un profil qui n'est pas type, hein, euh, mhm. difficile d'ailleurs à déterminer. Et la question qu'on vous pose à l'instant, vous pouvez nous appeler euh, donc euh, pour en parler, c'est quels sont sur quels critères en fait vous vous basez pour choisir votre nounou 88 628 7878 ou sur Facebook, écrivez-nous et racontez-nous comment vous choisissez donc votre nounou. On écoute un peu de son et on se retrouve juste après GSK, le titre Panam Westside. Yeah. On est à panam et je t'amène une ambiance Westside. Yeah. Yeah. Charlie ne vient pas trop à forcer ta jalousie devant moi. qu'elle t'est tombée, c'était avant toi. Tu peux check, check mon téléphone. Je passe les codes sur mon iPhone. Je sais que tu le sais, tu l'as senti, que je suis sincère avec toi. Toutes les grosses, c'est du passé. Charlie, ne me teste pas, forcer ta jalousie devant moi. Toutes les photos vidéos sur lesquelles t'es tombé, c'était avant toi. Tu tu peux check, check mon téléphone. J'ai pas mis les codes sur mon iPhone. Je sais que tu le sais, tu l'as senti, que j'étais sincère avec toi. Donc ça c'est du passé. T'es ma avant toute chose. Ne fais pas la haine, attends-moi qu'on soit posé. C'est l'heure de la remise en cause. Ne brise pas le fun que toi et moi on a imposé. Ne force pas ta jalousie devant moi. Car je n'ai rien fait. Donc ton drama de série, mais moi je m'en fous. j'en fais sur un grand coup. T'as les couilles à manigancer. Tu montes dans les octaves un peu ses pensées. C'est pas contre toi, mais j'ai d'autres choses à penser. Charlie, ne viens pas trop avancer ta jalousie devant moi. Sur les photos vidéos sur lesquelles t'es tombé, c'était avant toi. Tu check, check mon téléphone. J'ai tapé mes codes sur mon iPhone. Je sais que tu le sais, tu l'as senti, je suis sincère avec toi. Tu sais que c'est du passé. Donc je m'équipe dans ma web Je suis là, je suis posé, je chill, ton soir relaxé, rejoins-moi dans ma Side. said, fuck it. The salesman's like, what up? What's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said, I got the one for you. Follow me. Ooh, it's too real. Chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy on two wheels. 800 cash, that's a hell of a deal. I'm headed downtown, cruising through the alley, tiptoeing. George Birdman. Goddamn, man, everybody got Bugattis. But I'ma keep a hella 1987, head into the dealership and drop a stack and cop a Kawasaki. I'm stunning on everybody. Hella rock pasta the wasabi. I'm so low that my scrotum's almost dragging up on the concrete. My seat is leather. I ride a line, it's pleather. But girl, we can still ride together. You don't need a Uber. You don't need a cab. Fuck a bus pass. You got a moped, man. She got 1988 Mariah Carey hair. Very rare. Mom jeans on her derriere. Throwing up the west side as we tear in the air. Stop by Pipe Place. Throwing fish to a bird downtown, downtown. downtown. like a French pimp from back in the day. I take her to Ponderay and I watch her skate. I mean, water ski, Ollie Ollie oxen free. I'm perusing down forth and they watching me. I do a headstand and eagle lands on my seat. Well, hello, but baby, the kickstand ain't free. Now, do you or do you not wanna ride with me? I got one girl, I got two wheels. She a big girl, that ain't a big deal. I like a big girl, I like them sassy. Going down a back street, listening to Black Street running around the whole town. Neighbors yelling at me like you need to slow down. Going 38, Dan, chill the fuck out. Mow your damn lawn and sit the hell down. If I only had one helmet, I would give it to you. Give it to you. Cruising down Broadway, girl, what a wonderful view. Wonderful view. There's layers to the shit, player. Tiramisu, tiramisu. Let my coattail drag, but I ain't my suit. Downtown, downtown. et 37 minutes, c'est le rendez-vous des Yai sur Vibe Radio. On parle de la nounou. Alors la question qu'on a posée en premier, c'est justement sur quels critères est-ce que vous vous basez pour choisir votre nounou Quels sont vos critères Quel est le profil type en fait, selon vous, d'une bonne nounou Et d'ailleurs, je commence à poser la question à, vous les filles, Rabia, Seinabo. sur quels critères est-ce qu'on choisit en fait une nounou exactement moi, ok, vas-y, c'est. C'est-à-dire comment on passe cet entretien d'embauche là Parce qu'on est le patron à ce moment-là. Oui, mais justement, <laughs> c'est assez euh, difficile en mhm. fait. Euh, bon, peut-être que ça vient avec euh, l'expérience parce que c'est aussi une expérience à avoir en tant que mhm. personne qui cherche une nounou. Et effectivement, passer un, un, un, un entretien d'embauche euh, c'est pas euh, un, métier de comment dire, c'est un vrai métier, je veux dire. Mhm. Mhm. Et à, un moment donné, est-ce que nous avons justement les bons euh, principes pour le faire Alors, on, se base souvent justement sur le, premier abord, qu'est-ce que cette personne nous inspire. Oui. On pose un certain nombre. Le, feeling du le départ, c'est important. Hein, le feeling est important. De, voir une personne, d'avoir un feeling ou de voir que c'est sentir qu'on a quelque chose. C'est ça. Euh, un feeling avec ces personnes. Un feeling. Et après, puisqu'on est au Sénégal quand même, des, des, la recommandation est assez importante. Donc souvent, on, trouve par recommandation parce que quelqu'un nous a dit que ah, je, je, connais quelqu'un qui cherche, etc. Donc il y a, bon, ces prérequis-là à peu près. Mais une fois qu'on est devant la personne, c'est vraiment la personne, ce qu'elle nous inspire, euh, de la, manière dont elle répond aux questions, mhm. euh, son attitude, mhm. c'est très important. Mhm. Euh, et effectivement, poser vraiment toutes les questions pour cerner la personne, d'où elle vient, quel est son background justement professionnel, pourquoi elle a quitté son, son précédent emploi, aussi identifier la personne parce que bon, il y a aussi, même si on, a tendance à, évoluer dans ce cadre informel, le minimum serait d'avoir justement l'identité exacte de la personne. Et, j'aimerais même dire vice-versa, en fait. Mhm, ben vice-versa, effectivement. Alors, justement, par rapport au procédé, est-ce que vraiment on procède, oui, Rabia, euh, comment est-ce que toi tu procéderais par exemple pour recruter une personne, euh, un employé de maison En fait, bon, comme j'ai demandé tout à l'heure, il y a deux profils. Il y a déjà la personne, euh, parce qu'en général dans les familles, on, a une nounou, celle qui s'occupe des enfants, et une personne qui s'occupe du ménage. En général, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mm. Parce que je me dis que bon, après une personne, surtout quand on a des enfants de bas âge, elle ne peut pas s'occuper et des enfants et du ménage, surtout quand on n'est pas là. Mm-hmm. Donc moi, vraiment, le premier critère, c'est la recommandation. Mm important. Ah, oui, surtout pour celles qui s'occupent des enfants, c'est la recommandation je veux dire, c'est de, façon euh, incontournable et mhm. indispensable. Donc il faut absolument que cette personne soit recommandée, euh, que tu connaisses une personne qui connaît, euh, qui pourrait la cautionner entre guillemets. très bien. On, a, un appel au 88 628 7878. Allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien ça va. bien. bien, Fatimé tout. Oui, ça va. Alors, tu sais participer à l'émission Oui, on t'écoute. C'était intéressant quand mhm. même. Mhm. Et même hier, j'ai écrit sur ça, mhm. euh, mais euh, c'était orienté euh, l'émission. Oui. Juste pour vous dire un secret. Oui on l'entend très mal. Oh là là. <laughs> On l'entend très très mal. Fatima tout, je te demande de rappeler s'il te plaît. Euh, je pense qu'il y a un petit problème de réseau. Mhm. Voilà. Donc euh, tu, tu, me disais Rabia que euh, vraiment ton premier critère recommandation. Oui, c'est la recommandation. Donc en général, si tu cherches une nounou, tu demandes à des personnes mm. de te faire te, mettre en rapport avec une personne qui, cherche du boulot. Il faudrait oui, puisse. c'est important. Mhm. Mais en fait, on, revient à, cela parce que euh, ce que disait Rabia en termes de, répartition justement des tâches mhm. domestiques, d'avoir une nounou et d'avoir quelqu'un qui s'occupe du ménage, c'est parce que aussi nous, notre quotidien et la société, elle a évolué. Mhm. Parce que à, l'époque, il y a 30 ans ou 40 ans, les femmes ne travaillaient pas. Donc même si elles avaient une aide ménagère ou mhm. une nounou qui les aidait, mhm. elles étaient impliquées dans la tâche, dans les tâches de la maison. Donc il suffisait juste d'avoir une aide ménagère et ça suffisait. Mais maintenant, aujourd'hui, on, on était aussi dans des concessions familiales qui nous aidaient à pouvoir euh, justement euh, être dépannées en cas de besoin. C'est ça. Moi, moi je, je, je, je, trouve vraiment important de, de revenir sur euh, comment on fonctionnait il y a 30 ans, justement, et pourquoi nous, on avait la même nounou pendant 20 pendant Des années, ah oui, pendant des années. Exactement. Et pourquoi ça a changé aujourd'hui À l'époque, en fait, c'était une question d'amitié familiale. Il y mhm. avait deux familles qui étaient amies depuis des générations. Mhm. Et de la même manière qu'un griot va suivre une mhm. famille euh, et sur toute sa filiation, il y avait aussi une famille comme ça qui suivait et qui était là, en fait, pour euh, justement, c'était même pas des, un emploi, c'était juste quelqu'un qui était chez nous mhm. euh, pour être, euh, pour nous aider en fait en tant que femme. Mhm. Et généralement, elle, quittait pour aller se marier ou mhm. euh, parce que bon, elle s'est mariée, elle a eu des enfants et que maintenant, maintenant justement, elle doit un peu plus s'impliquer dans l'éducation de ses propres enfants. Mais ça faisait que justement cette relation de confiance et cette recommandation là, que Yabalna que, que c'était important. C'est vraiment très important. Et c'est ça qu'aujourd'hui qu'on essaie justement de perpétuer avec euh, les, mutations, on va dire, euh, de notre société. Mais mhm. cela, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit euh, laisser à la à la discrétion des experts, donc des personnes qui sont spécialisées dans les prestations de services. services. C'est ça. On a un appel au 88 628 7878. Allô oui. c'est Fatima, et tout qui revient. Alors, on t'écoute, tout. Oui, je, voudrais juste vous dire un secret. Oui. Euh, par rapport au nono. Mhm. Euh, parce que c'est le cœur qui est important et mhm. la propreté dans ça. Mhm, et pour savoir le bon cœur, juste, il faut, attendre que l'enfant pleure. Si vous lui donnez un, au nono, s'il ne pleure plus, ça veut dire que <laughs> C'est un conseil que je vous donne. J'ai quatre enfants. Uh-huh. Et j'ai des jumeaux, ce sont mes aînés. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, euh, euh, je vais vous donner un exemple. Par mm-hmm. exemple, si vous alliez au salon, des fois, il y a des gens, quand ils vous tressent, elles vous tressent, euh, ça fait mal. Mais il y a des gens, par rapport à eux, quand ils vous tressent, ça fait pas mal. Mais après, ça fait mal. Ça reflète du cœur. D'accord. <laughs> C'est un conseil que je vous donne. oui, c'est vrai, qu'on se euh, base beaucoup sur. C'est vrai qu'on pourrait se baser. pas on n'est pas tous mères. Il y a des mamans qui ne sont pas mères. Oui. Mhm. Parce qu'on on, tient deux fois notre enfant, mhm. mais ça continue de pleurer. Mhm, Parce qu'on a euh, les méchots. Oui. des fois, il y a, des gens, qu'on ne les connaît même pas. Quand elle, euh, prend l'enfant, l'enfant s'arrête arrête de pleurer. C'est vrai que c'est euh, indicateur quand même. Hein. C'est vrai que oui, les on, serait, On <laughs> euh, serait favorable, en tout cas, à une personne à qui on, donne notre enfant et que l'enfant arrête de pleurer. Par exemple, moi, je donne personne à mon enfant. Mhm. J'ai même laissé mon travail quand j'avais les jumeaux et les deux autres mhm. euh, pour, mes enfants. Mhm. Parce que je me dis que même ma mère, je je, je, je confie pas mon enfant. Ah oui. Je préfère la garder moi-même. Ah d'accord je suis plus mère euh, qu'une autre mère. Ah, d'accord. c'est euh, ça que je me suis dit. D'accord. Donc, tu, voudrais pas, euh, tu n'aurais pas confiance, toi, à une nounou pour regarder tes, enfants Non, j'ai confiance en personne qu'en moi-même. Ah. Ouais. <laughs> Très Mais bien. Sinon, c'est un conseil que je vous donne. Mhm. Parce que euh, j'ai pris l'exemple sur moi-même. Mhm. Des fois, même si j'entre dans un bus, Mhm. Euh, si je tiens, il y a des enfants euh, qui pleurent, mhm. je m'approche seulement, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent de pleurer. Ils me regardent comme ça. Et amis aussi. T'as un don, toi, euh, Moi, je ne sais pas. <laughs> mais je sais que je n'ai pas un mauvais cas. Mhm, des fois, j'ai des amis, quand leur enfant pleure et que j'arrive, oui. toute la journée, je suis là-bas. Ils ne pleurent pas. Donc, ça veut dire que c'est un conseil que je donne quand même non mais c'est un très très bon conseil. En, plus, c'est vrai que quelque part ça nous ça nous euh, renseigne beaucoup. Effectivement, avoir un bon cœur, être gentil, une personne foncièrement gentille, c'est quand même très important lorsqu'on choisit. Ça euh, reflète dans les mains. Mhm. Le bon cœur, ça se reflète dans, les, mains. ouais. <laughs> Si on tient euh, l'enfant, parce que l'enfant est innocent par rapport au grand. Uh-huh. Donc si on le tient, mhm. même s'il si, c'est a quelque chose de mal, il va plus pleurer. D'accord. Très bien. Merci Fatima tout pour ton. Merci beaucoup. je suis toujours à l'écoute. Ah ben oui, on le sait. Hein. On sait que tu nous suis très euh, activement sur les réseaux sociaux, partout. Merci en tout cas pour, tout. Très bonne journée. Et bien des choses aux jumeaux. À bientôt. <laughs> Au revoir. Il est 10h47 minutes. Voilà, appelez 88 628 7878. La question qu'on vous pose à l'instant, c'est comment est-ce que vous faites pour choisir votre nounou Sur quels critères est-ce que vous vous basez On se retrouve juste après la pub. This is Vibe. Vibe Radio. Vibe Radio. Vibe Radio. tes oreilles, tu vas en prendre plein les yeux avec les bouquets Canal+. Plus de 200 chaînes et radios pour s'ouvrir sur le monde et le décodeur à prix exceptionnel. Direction Jurassic World. Veste cuir de dino, c'est 100% aventure sur Canal+. Évasion en mode baroudeur, séducteur, avec National Geographic Channel. Avec plus de 15 chaînes d'infos dont France 24, j'ai toutes les tendances mondiales en direct. Et pour les mini-explorateurs du style, cap sur Gulli Africa. Les bouquets Canal+, c'est l'offre la plus stylée de la télé avec toujours plus de chaînes infos, jeunesse, découverte. En plus, le décodeur est à un prix exceptionnel de 12 000 francs à partir de la formule Évasion Plus. La parabole est offerte et l'installation garantie pendant 6 mois. Stylé Voir tarifs et conditions dans votre boutique Canal+. Plus. Radio Il est 10h52 minutes. On vient d'écouter donc la, participation de Fatimé tout, à l'heure qui nous mm. disait par rapport au choix, sur quels critères on se base pour choisir une nounou eh bien, euh, donc, euh, il y a, euh, le cœur, comme elle disait. Le cœur, c'est très mm. important, hein, le cœur. Oui. oui. cet aspect un peu maternel, mm-hmm. en fait, mm-hmm. qu'on doit retrouver chez nous. Parce <laughs> qu'effectivement, comme on disait, ça doit être quelqu'un qui, nous assistent. Donc, nos enfants doivent sentir cette même chaleur maternelle. Oui, tout à fait. Voilà, quand on n'est pas là et qu'on les confie à cette personne-là. Mais c'est vrai, vrai, que c'est un bon test qu'elle nous a, en tout cas un bon euh, euh, conseil et un bon secret d'ailleurs qu'il faudrait appliquer. Si le bébé pleure, vous lui donnez à la nounou pour voir comment il réagit. Si le bébé se tait, euh, <laughs> il sait que c'est une bonne nounou. Sinon, non, t'es pas d'accord, Rabia Non, pas du tout. Un bébé peut pleurer parce qu'il a mal au ventre ou autre chose. Oui. Mhm. Je veux dire, euh, après, c'est vraiment. Va se calmer parce que cette euh, personne-là. Tout dépend. Euh, Vous savez, les enfants savent pas tricher. Mhm. En général, comment on peut savoir si c'est une personne qui a un bon cœur ou pas mhm. quand l'enfant s'intéresse à la nounou ou pas uh-huh. Parce que les enfants, on ne peut pas les obliger à nous aimer ou mhm. à nous apprécier. Et j'ai remarqué qu'en général, moi, j'avais une bonne quand elle était à la maison. Euh, elle, quand la nounou n'était pas là et que qu'elle était là avec les enfants, les enfants s'intéressaient jamais à elle. Ils n'étaient mhm. jamais avec elle. Mhm. Et euh, une fois, je l'ai, je entendu mal parler à mon fils. Et mhm. une autre fois, mon fils était tombé. Elle n'est même pas venue le, tu vois, le consoler, quoi. Et c'est après ce genre de petits détails qui fait qu'on sent que que, cette personne, ça le fait pas. Et les enfants sentent ça. Les enfants le sentent oui. Donc, il faut, on a vraiment besoin que ce soit une personne affectueuse, en tout cas aussi affectueuse qu'on l'est. Alors, on a au téléphone une nounou. Euh, Tata Nounou, on vous a parlé d'elle au début de l'émission. Euh, elle est nounou depuis 30 ans euh, pratiquement et elle, vient nous parler de son expérience. Allô? Ah oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien, Tata Nounou. <laughs> <laughs> Merci d'avoir accepté de participer à l'émission, Tata Nounou. Merci à vous aussi. Alors. Euh, Alors oui, Tata Nounou, déjà en fait, euh, on voulait savoir pourquoi en fait, comment ça se fait comment c'est Liguebi, mhm. en fait. Mhm. Bon, euh, bon, moi je remercie euh, toutes les mères. Mhm. Bon, Dylan est encouragé pour commencer. Merci. Euh, donc euh, les noonu bon euh, en fait il faut que nous bëgg xale d'abord. Mhm. Ah. voilà parce que c'est un truc qui se commande pas on les aime. Mhm. on les aime on aime les enfants d'abord. Mhm. en plus donc l'amour de ces enfants moi, tax nga bëgg a nekk nunu si si le boulot se présente bon c'est un truc boo xam voilà donc xale euh, euh, c'est vrai que euh, Khalé, xam na koo xam ak parce que l'enfant ne triche pas. Mhm, loolu mhm. oui c'est ce qu'elle disait effectivement que on, et, mais comment on sait justement que comment on peut savoir qu'une personne aime un enfant ou n'aime pas euh, mhm. Donc c'est ça parce que l'enfant il faut que la personne comment euh, l'enfant parle avec euh, la personne, mm-hmm. comment elle fait, comment, il se blottit euh, sur elle, mm-hmm. quand il veut quelque chose, il lui demande. Donc, l'enfant est, vraiment, je ne sais pas si. naturel, quoi. Mm-hmm. Naturel. Un peu comme avec sa maman, en fait. Emma, oui comme, avec sa maman. Mm-hmm. Donc, c'est en ce moment euh, qu'on sait que vraiment cette femme-là, elle, aime, les, enfants. Elle s'en occupe bien. Mm-hmm. Elle fait attention aux enfants aussi. si si c'est important Légui tata Nounou, yow commencé lan commencé euh, les bi comme euh, les mhm. mhm. mhm. donc la l'amour des enfants t'a donc amené à, faire ce métier mais moi j'aimerais savoir ça fait quand même 30 ans que tu fais ce métier euh, est-ce que ce n'est pas quelque chose de difficile comment ça se fait que tu sois resté autant de temps à faire ce métier de nounou. voilà franchement pour vous dire c'est vraiment difficile. Mais quand on a l'amour des <laughs> enfants, mhm. euh, au fond, c'est pas, euh, ça passe quoi. Mhm. parce que. Uh-huh. voilà, tu t'en rends même pas compte. Mhm. Donc, euh, c'est comme si tu étais avec tes propres enfants. Oui. Uh-huh. Est-ce qu'on peut dire que tu, as aussi eu la chance de tomber sur des familles, quand même, avec lesquelles tu t'es entendu suffisamment pour que ça te donne envie de rester Voilà, c'est ça aussi. Parce que, par exemple, y, a, y a, la confiance mhm. euh, qui règne entre la maman et, la nounou. Il mhm. mhm. euh, y a la confiance, il y a le respect. Voilà. Donc, la, la, nounou aussi, elle doit être quelqu'un qui, vraiment, c'est pas parce que maman est là avec les enfants, donc je vais, je vais les aimer au, devant leur maman. C'est un truc qui est naturel, tu le fais sans que maman n'est pas là. D'accord. Voilà baña baña nebo bi dal baña tricher bi. il n'y euh, a pas de l'hypocrisie. Mm -hmm. wow. Il y a pas. Oui. Parce que il euh, y, y, y, a, des mamans où ça, tu, si tu le fais, ça saute euh, aux, aux, yeux. Mhm. Exactement. Mhm. En fait, c'est ça. On ne peut pas tricher. Mhm. Voilà, c'est de la triche. On ne peut pas tricher avec les enfants, même avec la maman. Mais, moi, j'aimerais aussi savoir, hein, c'est quand même un métier avant tout, un boulot avant tout. Comment on fait quand même pour garder la distance Parce qu'il y a quand même ces distances-là. Ou bien, avec le temps, tu deviens un membre de la famille. Comment ça s'est passé Parce Pourquoi que fait. Mm-hmm. Voilà, c'est uh-huh. dur, oui. Parce qu'après, euh, vraiment, donc, euh, euh, je ne peux pas dire l'amour l'amour maternel, mais il y a, y a, un amour, je ne sais pas je ne sais pas le définir, mm -hmm, qui, te lie, aux, enfants. Mhm. Mhm. Donc, euh, euh, vraiment, c'est vraiment, assez fort. Mhm. C'est fort, c'est fort. Si, si. Mais justement, yo, pendant euh, li kër nga justement, est-ce que am na ça s'est mal passé? Euh, avec les enfants, non, ça, non, je ne me, me, le rappelle pas vraiment mais avec tes employeurs ni ni la aussi donc ça a commencé par ni ma parce que mhm. euh, bon euh, après donné euh, gui confiance continue, donné de tout ça là. mon mhm. donné tax ils ak mhm. voilà. entre parenthèses je l'avais à 11 ans. oui quand elle est revenue à Dakar, elle m'a invité, à euh, m'a présenté son fils qui a. Ça. Oh là là. Ah, <laughs> Formidable. Ça m'a vraiment touchée. Euh, mm-hmm.

ñooñu daal li ma leen di conseiller mhm. mooy na fekk affaire boo xam ne vraiment nañ ko bëgg mhm. voilà mhm. dugg ci biir famille bi euh, respecter leen waaw loolu moom am na solo voilà le respect waaw euh, la décence voilà euh, yërmande tout ça là donc xale yi bu ñu gisee loolu yëpp respect bi ngeen am ce qui se joue ci ci entre yaay yeeg papa ji ak ak yow. Mhm. confiance boobu ak respect boobu nekk. Mhm. bon xale yi bon euh, pour pour nga yore leen yow aussi loolu nga leen di inculquer. c'est mhm. ça. donc nga yërëm leen. yar leen boo gisee loo xam ne. Euh, jaaduwul jaaduwul nga dindi leen ko ci. Ah, euh, loo xam ne seen yaay aussi mi ngi koy bañ ci seen doom. nga jàppale ko nga ko si si parce que. pour par exemple xale bi daal pour ma def maa sonal ma noppalu ci moom xaaral ma ma jox ko lii daal génn ci alors que loolu daf koy gaañ. xale dañ koy yar. wala xale dañ koy yar. yow daal nit ki bu la wóoloo bàyyi la këram. pour nga xoolal ko ay xale. vraiment qualité googu war nga koo mën nga war nga koo mën a fësal jar ko daal. waaw dimbali ko parce que bu dul dara sax ci ëllëg yow ci say doom. bilaay. nga dimbali ko jàppale ko. yërëm ko xale yara parce que xale muumin la xamul dara mm-hmm. Mm-hmm. dégg ah. nga bañ bañ ko bàyyi muy wax ay wax yoo xam ne waru koo wax ay affaire u saaga yooyu vraiment waaw Ça se voit vraiment que, que, tu aimes les enfants, Tata Nounou. Hein. Ah oui, non, non. Et je vois, je vois <laughs> d'ici après tous les appels qu'on va recevoir pour, <laughs> pour demander son numéro. Je cherche une nounou, Tata Nounou. D'ailleurs, si tu as quelqu'un à me conseiller, vraiment, je cherche une nounou. Il n'y a, aucun problème, il y a aucun problème. En tout cas, merci beaucoup merci pour ton. Beaucoup. Merci, Tata Nounou. Oui, tu as une question ah, euh, ben, ben, non, non, c'est pas une question, plutôt euh, une petite dédicace à une amie qui est en train d'écouter là en live et qui dit qu'elle aurait aimé appeler elle s'appelle Aïssatou May. Coucou Aïssatou. Et voilà. Et <laughs> voilà. Dis-lui euh, que non, Tata Nounou n'est pas disponible. C'est pas la peine. <laughs> Merci en tout cas, merci nounou, vraiment des, nounous comme toi. Euh, voilà, wow. il n'y en a pas, ça court pas les rues. Oui, tout à fait. je pense que justement, des structures devraient se créer et voilà, et, des, nounous comme Tata Nounou devraient être là pour les former et surtout sensibiliser les jeunes que c'est un métier qu'il faut aimer pour le faire. C'est comme les instituteurs, les éducateurs. Voilà. Les enfants, c'est difficile à gérer. C'est un métier à vocation. Voilà. Un métier à vocation, c'est pas tout facile. Merci beaucoup Tata Nounou, passe une très très bonne journée d'ailleurs. On va rester en contact. Ok, <laughs> permettez-moi de, remercier un couple vraiment euh, qui m'a fait plus aimer euh, le métier de, oui. franchement. Uh-huh. Elle, euh, qui, Madame Seynabou, c'est... <laughs> <laughs> Madame Seynabou. Oui, Madame Seynabou, de, qui tu parles. D'accord. Très bien, merci en tout cas. Bonne journée. Merci Tata Nounou. <laughs> Merci. Voilà, c'était Tata Nounou qui nous parlait de son expérience. On a un autre appel au 88 628 7878. Allô Bonjour. Bonjour. Bonjour. <laughs> Bonjour Bonjour. Ça va bien Bonjour. Bonjour Mariam, je sais pas si elle est là. Euh, Taylor, encore une. Ah, ah salut Ami. <laughs> Ah, ami. Ça va très bien Ami, merci beaucoup pour ton appel. Hmm. Alors aujourd'hui, bah on parle d'un sujet que, que, tu connais très bien, la nounou. Hein. la nounou, quand on a une femme active, on a besoin d'une nounou pour nous seconder. Alors aujourd'hui, mhm. on parle, on commence d'abord par parler des comment on choisit sa nounou. Est-ce que toi, tu as une, une procédure Mm. pour recruter une nounou, comment tu t'y prends euh, Il faut dire bon, ça vient avec l'expérience. Hein. Mhm. Mm. Euh, maintenant, j'arrive à. Je vais pas dire que j'arrive à détecter d'emblée la bonne, mhm. celle qui est, bien, mais euh, j'ai maintenant des critères qui me permettent quand même de ne pas trop trop me tromper. Mhm. C'est-à-dire dès le premier, dès le, dès le premier contact, je la sens, je sens que celle-là, je pourrais faire avec elle. D'accord. Et c'est quoi exactement euh, bon, Déjà, bon, la, la, tenue, hein, je veux dire la propreté de la personne, mm-hmm. euh, pas de khessal, mm-hmm. euh, <laughs> pas des greffages qui arrivent jusqu'aux fesses, pas de fossiles voilà, quelqu'un de correct. D'accord. <laughs> Et pour quelle raison ah, aussi, Ah, bon, le bon, après. Bon, khessal, ok, maintenant les fossiles et tout. <laughs> Elle a envie d'être coquette, là. Mais elle a besoin d'être coquette. contre le khessal. Non, le khessal, on peut comprendre. Non, les fossiles le make-up et tout, non Aussi Non, non, non, elle peut le faire le week-end, mais pas, voilà, je veux pas une avec des faux cils, des faux ongles dans ma cuisine. Pour moi, ça va pas ensemble. Ah, donc, ok. ah oui. C'est pas vite fait, on a un ongle dans la sauce. Hein. Voilà, <laughs> et, ouais, exactement. Il y a les enfants, euh, elle va les griffer, etc. Les ongles, les ongles propres, bien coupés. Mm-hmm. Euh, on fait attention à ces petits détails-là, mm-hmm. sa façon de parler, euh, etc. Mais comment tu fais Juste pour savoir, est-ce que tu, par exemple, tu demandes montre-moi tes mains ou bien c'est vraiment discrètement que non, tu... tu la regardes, tu l'observes ah oui. discrètement. Tu l'observes <laughs> ah discrètement. Très bien. Mhm. Voilà, et maintenant, dans dans, au cours de l'entretien, c'est dans sa façon de parler, dans sa façon de se tenir, tu peux savoir si c'est une fille qui, a même qui a reçu une certaine éducation ou pas. Mhm. Voilà, dans la, voilà, ça, je veux dire, dans tous les entretiens, il y a des choses qui se font, quoi. Oui, on arrive à savoir, à savoir, voilà, il y, a des, signaux qui sont là, mhm. on arrive à savoir. Et, moi, j'aimerais savoir, parmi, quand tu dis dans sa façon de parler, euh, dans, justement, les, sujet sujets de conversation, vous parlez de quoi exactement Est-ce que tu lui, tu lui poses parfois des questions test, un peu comme dans un entretien d'embauche, hein, des questions test euh, pour savoir comment la personne réagirait dans telle ou telle situation Ou bien c'est plutôt vraiment bon, des il questions. Faut savoir, non, des questions basiques, parce que mhm. c'est quand même aussi lié au niveau d'études de ces filles-là. Oui. Bon, à part rentrer aussi dans de grands entretiens formalisés comme, dans, des bureaux. Mais quand même leur poser quelques petites questions. Mhm. Bon, qu'est-ce qu'elles ont fait euh, dans leurs euh, précédents travaux Est-ce qu'elles savent faire ci Est-ce qu'elles savent faire ça euh, si elle vous dit par exemple qu'elle sait faire la cuisine, tu lui demandes qu'est-ce qu'elle sait faire exactement. Est-ce que tu sais faire de la cuisine européenne Elle te dit oui, tu vas lui dire bon. Euh, Est-ce que tu sais faire un gratin, par exemple C'est quelque chose de basique. D'accord. ah oui, voilà une façon de tester. Un peu, un de Ah oui. Mhm, mhm, voilà, mhm. je vais lui demander. Euh, elle me dit, par exemple, je sais faire de la cuisine. Ah, tu sais faire de la cuisine européenne. Ok. Est-ce que tu sais faire un gratin bah, oui. là que tu vas te rendre compte qu'elle va te dire non. Donc, qu'est-ce que tu sais faire euh, Elle va te dire, par exemple, je sais faire des grillades, etc. Tu regardes maintenant si toi, ça correspond à ce que tu veux. Mhm. Si tu veux un peu plus, ben, tu iras chercher une cuisinière. Si, mhm. bon, tu peux te contenter de, de steak, euh, de faire des frites, etc. Mhm. Ben, voilà. Mais bon, il faut quand même, il faut quand même avoir un petit entrain. D'accord. Alors, sérieux avec elle. Maintenant, par rapport à l'enfant, parce que euh, à la base, c'est quand même une personne qui vient aussi s'occuper des enfants. D'abord, comment savoir que c'est une personne bonne pour nos enfants C'est-à-dire euh, qu'elle saura les éduquer aussi, qu'elle saura s'en occuper comme il faut. J'avoue que c'est un peu difficile. Ça, c'est mhm. des choses qui, qui, que, que, qui se, qui se, qu'on arrive après à voir quand elle est chez vous. Mhm. Bon, moi, mon premier critère déjà, c'est la propreté, et comme j'ai dit, le reste, etc. Mhm. C'est voilà, c'est la netteté de la personne. Maintenant, une fois qu'elle est à la maison, moi, je pense qu'il faut la former. Parce que euh, moi, en tout cas, toutes les filles que j'ai reçues, elles, ont beau me dire j'ai travaillé aux Almadies, j'ai travaillé à Mermont, j'ai travaillé ici et là, mhm. mais quand elles arrivent chez moi, j'ai l'impression qu'elles n'ont jamais travaillé. Mhm. Mhm. Oh, je reprends tout à zéro. En tout cas, moi, j'ai jamais eu une qui m'a qui m'a marqué ou euh, j'ai pas été obligée de, de, la formater selon mes mes, mes J'ai toujours, voilà, les, les, les, les, premiers jours, je suis avec elle, je lui montre, je la, je la laisse pas faire je lui montre ce que je veux et je suis présente. Mhm. Maintenant, bon, c'est un peu difficile avec euh, quand on travaille, ça, je, l'admets, mhm. mais il y a, y, a, y a, quand même un, minimum de mhm. la part de, de la YAI, un minimum d'efforts qu'il faut faire pour que ça se passe bien. Parce que moi, j'ai l'impression que ces filles-là, en fait, c'est, euh, bon, voilà, il y, a, y a, la formation n'y est pas, nos modes de vie sont différents. Bon, on a beau dire, euh, elles ne sont pas éduquées. Je pense qu'elles sont éduquées. Il y en a vraiment qui sont bien, qui ont reçu de, bonnes éducations. Elles ont des valeurs. Mais seulement les modes de vie sont différents. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà. Aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai surtout parce que j'en ai une qui nouvellement. nouvelle. elle a fait un mois. Mm-hmm. Elle a vu dans un, dans, un gobelet. Elle l'a remis dans les gouttoirs. Oui. Je veux dire, moi, ça me choque. Mais elle, ça la choque pas parce que dans son village, on met une bouteille, on met un verre, chacun passe, boit et remet. Mm. Oui. Alors que nous, on nous a habitués, quand tu bois, tu remets dans, le, dans la bassine pour prendre le lave et tu vas, on mm. va boire. Mm-hmm. Donc, c'est des modes de vie qui sont différents. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mal éduquées, oui. mais, il, faut, il, faut, il, faut, voilà, il faut les formater. D'accord. Mais... Il, faut, euh, prendre le temps de les formater. Très bien. Donc, c'est vrai que ça soulève une question importante qu'il faut les former. C'est pour les personnes, il n'y a pas d'école de nounou, on est bien d'accord. Donc, à part le cœur, elles ont beau avoir un bon cœur, etc., ou aimer les enfants elles ne savent peut-être pas comment on fait ce travail. et donc, il faut effectivement leur montrer. Pour moi, c'est moins compliqué. C'est l'inverse qui est beaucoup plus compliqué. Une personne qui sait bien faire son travail, mais qui n'a quand même pas le cœur ni euh, la patience euh, pour, pour, gérer les enfants. Mm, mm, mm. Ça, ça, ça, c'est vraiment... Ça, voilà, ça, il n'y a pas moyen. Mais si c'est une personne qui a un bon fond mm-hmm. et qui euh, a de la patience et tout, mm-hmm. ah, elle peut toujours, voilà, certaines valeurs, on peut toujours la former par rapport à nos habitudes, nous, mm-hmm parce que voilà, il y a les règles de base dans, mhm. tout ce qui est hygiène et tout, mhm. mais quand même, on a nous notre façon de fonctionner quand on mhm. est dans notre maison. Exactement. D'accord, très et Moi, je voulais juste revenir sur deux points, si vous le permettez. Oui, oui. Je ne sais pas si ça a été dit, malheureusement, j'ai pas de radio aujourd'hui. C'est un, des agences. Oui. Euh, depuis un certain temps, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'agences qui, font du placement de, de, de nounous. Et franchement, ces, agences-là, je trouve qu'elles ne font pas leur travail comme il faut. Oui. C'est vrai qu'il y a des agences aujourd'hui. Voilà, hein, moi, je me euh, lève, je suis au chômage. OK, mhm. je me dis, bon, je veux, je faire un peu d'argent. Mm J'ouvre mon agence. Et mhm. puis, euh, les bonnes, elles se disent, bon, OK, il y a Amy Taylor qui, a une agence de placement de, de, oui. Mhm. Je vais aller là-bas pointer. Mm-hmm. Et ces gens-là ne prennent même pas la peine de former ces filles-là. Oui. Et elles demandent cher. Il y en a plein qui demandent un mois de salaire. cest si vous prenez une fille à 50 000, vous leur donnez 50 000 francs de commission. Il y en a d'autres qui, payent, demandent la moitié. Ils ne prennent pas la peine de, les former, euh, effectivement, et même de répondre et, à nos Et les ensuite. ménage, etc. Mm-hmm. Et une chose élémentaire, basique, qui ne demande vraiment pas de gros moyens, mm-hmm. c'est prendre des références. Aujourd'hui, je suis une agent. Je prends une fille. Je prends trois références, ses anciens employeurs. Je vais les voir, je leur demande qu'elles sont passées, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle est partie, etc. Ça, c'est la moindre des choses. Oui, oui. Mm. Et ça ne demande pas grand-chose. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, si vous, vous pouvez le faire à votre niveau, interpeller ces agents qui fassent leur boulot correctement. Mm-hmm. Et la dernière chose, je vais conclure, c'est les YAI. Les YAI, je trouve aussi qu'elles en demandent trop aux nounous. Oui. <laughs> la YAI, qu'est-ce qu'elles ont Le sujet qui fâche. <laughs> non, c'est vrai. C'est la, nounou qui baigne les enfants. C'est la nounou qui couche les enfants. C'est la nounou qui fait la popote. C'est la nounou qui fait le ménage. C'est la mm. nounou qui lave les caleçons de monsieur. C'est la nounou qui, mange range les habits. Oh là là, oh là, là c'est trop. <laughs> Vraiment. Ah, mais Rabia, ne fait pas les gros yeux. il y comme ça. Sûrement qu'il y en a qui, le font, effectivement, parce que c'est vrai que. Non, il y a Hein. on, se décharge beaucoup trop parfois sur les nounous, euh. Euh, Elles alors qu'elles ne sont pas là pour tout faire non plus. elles ne peuvent pas penser à tout, ce n'est pas leur maison, c'est notre famille, tout à fait. <laughs> Mais c'est le, problème, le danger avec ce genre de, bah, ce genre de situation, c'est que si on a une, franchement une nounou qui est irréprochable, on, a, on ne fait pas exprès, mais on glisse des fois vers, euh, vers la, la paresse. Voilà, c'est la facilité. Et il faudrait toujours, bah, justement, euh, qu'on essaie de, s'autodiscipliner et de, Donc, se recadrer. Euh, toi, Ami, tu penses qu'il faut. Il y a des domaines qui relèvent de la, de, la femme, de la. oui. voilà. Il y a des domaines qui relèvent de la maman, oui. de l'épouse. Mm -hmm. Ça, mhm. pas des choses à déléguer. Quoi qu'il en soit, on ne délègue voilà, on peut pas tout déléguer. Et puis, il C'est vraiment la question de la distance, en fait, de la distance professionnelle. Et que mhm. chacune, justement, reste euh, euh, qu'il y ait justement cette barrière-là. Mhm. Il y a des choses effectivement que euh, après on s'étonne que effectivement qu'il y ait un certain comportement en retour de la mhm. part de Tout à fait, parce qu'effectivement bah il, y, a des nounous qui refusent de faire certaines choses, ils disent non ça ah ne bah rentre pas dans le cadre de mon travail. ça, ça c'est ça c'est quand même <laughs> too much. Mais mais, mais ce qui ce qui arrive en plus c'est que nos enfants on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus proches de la nounou que, bah de nous. Et il y a beaucoup, surtout des femmes actives qui, mhm. sont, entre guillemets, carriéristes. Mhm. En général, elles, sont, elles ont ce problème. Mhm. Les enfants sont beaucoup plus attachés aux nounous que qu'aux mamans. Et c'est dommage. Sans vous couper, sans couper. Samedi passé, j'étais à la de Jean d'Arc. Je peux vous dire que les deux tiers des enfants qui étaient présents étaient accompagnés des nounous ou des chauffeurs. Ah, ah, ah ouais, les ben voilà. Deux tiers des enfants oui, mais on en a parlé déjà d'ailleurs dans l'émission. Hein, de... Donc je peux vous dire, les deux tiers des enfants qui sont venus étaient accompagnés soit des nounous ou des mhm. chauffeurs. En général, voilà, ce, samedi, sont les hein. parents. Un samedi après-midi, non. etc. Euh, je travaille. Non, c'était un samedi. <laughs> Voilà. Très bien. Euh, c'est vrai, ça devient les parents de substitution. Le chauffeur, la nounou, ah, bah le, papa et la, nouvelle maman. <laughs> Non, vraiment, chacune à sa place. Parce que vraiment, j'aime bien ce parallèle-là de dire que quand on est dans un bureau ou dans mhm. son propre milieu professionnel, on va pas aller le faire le travail de son patron ou le mhm. travail de son assistante. Mhm. Donc vraiment, chacun doit rester dans sa, fiche de poste. Tout à fait. Et euh, <laughs> ben, c'est justement cette fiche de poste qu'on est en train de définir aujourd'hui. Merci, euh, merci beaucoup euh, à pour ton appel. Merci, Merci beaucoup. Ben, à très bientôt. Bonne journée. Voilà, vous pouvez donc toujours continuer à nous appeler au 88 628 78 78. On est ensemble jusqu'à midi. On parle aujourd'hui de la nono, comment la choisir, quelles sont les différentes préoccupations euh, qu'on a avec euh, cette personne, comment est-ce qu'on la choisit. On, d'ailleurs, on accueille tout à l'heure, dans quelques instants, une nouvelle maman qui est là, qui vient nous parler de son expérience. On écoute Zayn euh, et pour le titre Before » sur Vibe Radio. to get drunk. I feel all the right funk. If there's something I want, I'll take all the right wrongs. Now I'm gonna stay in my zone. I'm tired of picking that bone, and I can't be bothered to fight it no more. promise of love. Heartbeats the pump of my blood. No strings for you to pull on. You got your tongue in your cheek. So pardon if I don't speak. Into my cuts, into your song. de The Shin Sekai Survive Radio, les 11h21 minutes. C'est le moment d'accueillir une autre Yai qui est là. Elle s'appelle Maguette Diouf. Bonjour Maguette. Bonjour. <laughs> Ça Bienvenue. Bienvenue. Voilà, tu fais aussi partie de la communauté des Yai. Oui. Et donc, euh, tu viens aussi donner ton avis sur le sujet. Nous avons, euh, euh, juste avant de, donner la parole, on a une auditrice à l'antenne. C'est une autre Yai qui appelle. Elle s'appelle Aïsata. Aïssatou Sow. Allô? Hello. Oui, bonjour Aïssatou. Oui, bonjour. Il y a Seynabou qui est là. bonjour, Céline <laughs> ça va bien Ça va bien et toi ça va, alhamdoulilah. Bien. Alors, on se pose la question aujourd'hui, comment choisir notre nounou Quels sont, Sur quels critères, toi, tu te bases pour choisir cette personne Bon, euh, ça, c'est un réel souci pour tout le monde. Hein. Mhm. Moi, par exemple, euh, sur quoi je me base En fait, il faut que quelqu'un de confiance me présente la, la nounou. Oui. C'est vrai qu'on en a je parlé. sur ça, voilà, parce mm-hmm. que moi, je, le matin, j'arrive tard le soir, donc j'ai pas le temps de les former, les filles. Donc il faut que quelqu'un de confiance me présente la fille. Donc en général, je vais dans les agences. oui, oui, on t'écoute. Oui, oui, on a eu un petit souci technique, témoin, c'est ma faute. Euh, donc, sinon, euh, je, demande à des cousines, euh, la maman ou je sais pas, des, des gens de confiance en fait. Oui. D'accord, des gens de confiance. Oui. Et est-ce que tu fais passer un entretien Est-ce que tu as une, des questions types que tu poses à chaque fois pour, euh, pour, justement pour euh, mieux juger cette personne-là Non, non, particulièrement Mon feeling je, me base surtout voilà, sur le feeling et euh, mm je la vois faire un peu avec les enfants. Pour voir mhm. moi, il faut qu'elle aime les enfants. Mais après, on ne sait pas trop parce qu'on quitte le matin. Euh, elle peut nous dire oui, j'aime les enfants, j'ai des enfants et tout, je sais m'occuper d'eux. Mhm. Mais après, on ne sait pas trop. Moi, celle que j'ai actuellement, par exemple, elle a des enfants, mhm. mais euh, elle ne peut pas aider mon fils de 3 ans avec ses exercices parce qu'il a des exercices à l'école. Oui. Donc, c'est quand je rentre, moi, tard le soir, mhm. il est fatigué, qu'on est obligé de faire les exercices. D'accord. Mm. Ma fille qui a un an, par exemple, on la sort pas pour se promener. Mhm, elle passe toute la journée enfermée dans la maison. c'est la galère. C'est sûr que c'est la galère. Et justement. Et justement Exactement. Et, et, tu penses pas que justement, la, la solution justement, c'est d'arriver à former ces super nounous qui pourront peut-être euh, nous relayer sur toutes ces tâches-là Parce que c'est vraiment la question de la formation mhm. et de la professionnalisation. Exactement. Moi, avec ma belle-sœur qui est en France actuellement, mm. on a un projet, c'est toujours au stade d'idée actuellement, mm-hmm. mais on y pense, on veut euh, qu'elle rentre ici au Sénégal. Mm-hmm. Et on va mettre en place une structure qui va former ces nouveaux-là. On est en train de penser, voilà. Donc euh, actuellement, il y a plein d'idées comme ça sur la table et mhm. euh, je pense que très bientôt, euh, on va, on va, on va s'y mettre. Ce serait une bonne chose, effectivement. Mhm. Il y a un réel besoin. Oui, il y, a, y, a, un réel besoin et je pense que c'est une nécessité. Parce qu'aujourd'hui, moi, je, trouve quand même dommage qu'on qu'on ait à choisir entre peut-être cet épanouissement professionnel, le, nôtre, mhm. et, et, et, cette vie familiale. Aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir justement faire tout cela euh, et bien sûr euh, avoir le bon dosage parce qu'il n'est mhm. pas non plus question de passer sa vie au travail mhm. mais avoir ce bon dosage là avoir les personnes ressources qui vont nous relayer aussi bien pour les enfants que quand on va on va on va vouloir s'occuper de son jardin etc c'est vraiment la question de cette euh, professionnalisation de, des mm, prestations de services. Exactement, voilà. Il faut, il faut équilibrer, en fait, parce mm. qu'en général, nous, on passe notre vie à travailler et mhm. on laisse de côté euh, l'éducation de nos enfants. Oui. Vous voyez mhm. Mhm. ça euh, Ça, c'est un souci pour tout le monde, mais après, euh, il faut trouver l'équilibre. Oui. en général, on quitte, le boulot à 18h, on arrive chez nous à 19h avec des embouteillages infernales de Dakar on n'a pas le temps de passer euh, du temps avec nos enfants. En fait, on mhm. n'a pas le temps. Mhm. Et euh, les week-ends, moi, ce que je fais, par exemple, les week-ends, là, nous, elle est là, mais je fais tout pour passer le temps avec mes enfants. C'est mhm. Que moi, je, les lave, je leur donne à manger, tout. C'est moi qui fais tout, en fait. Donc, j'ai pas, j'ai même pas le temps de voir comment elle s'occupe de mes enfants le week-end. D'accord. Très bien. Voilà. Bah, on souhaite en tout cas que ce projet se réalise, hein, qui est euh, euh, euh, vraiment hein, une hein. mm-hmm. formation, une vraie formation pour les nounous, c'est important. Merci beaucoup Aïssatou pour ton, appel. Bonne journée, il est 11h26 minutes. On va passer la, la parole à Maguette. C'est vrai que on, a parlé euh, de ce qu'on euh, de ce que de ce qu'on voudrait, mm. de ce qu'on voudrait, du genre de personnes qu'on attend et tout. Mais qu'est-ce qu'on ne veut pas Qu'est-ce que ces personnes font chez nous qu'on ne veut pas Et justement pour pour, euh, la raison d'ailleurs de ce débat d'aujourd'hui, toutes les préoccupations qu'on a en fait, les soucis qu'on a avec ces personnes, avec les nounous. Alors merci tout le monde, j'ai la voix un peu cassée parce qu'on m'a réveillé de mon sommeil. <laughs> oh. C'était pour la bonne cause. Voilà. Alors euh, moi je suis une maman, j'ai trois enfants mhm. et comme toutes les aïe, ah, les nounous c'est un casse-tête. Mhm. Comme on a déjà dit, je vais pas me répéter. Mhm. Mais je pense que c'est un casse-tête, c'est pas seulement la photo aux nounous, mais c'est un peu aussi la photo aux Oui. Qui veulent, par exemple moi quand je cherche une nounou, je veux une deuxième moi. Oui. Et mhm. et j'ai pas le temps de la former. Donc c'est un problème. Mhm. Le problème de formation que Seynabou vient de, mentionner, mhm. c'est un, vrai problème parce qu'on veut que les, les, nous fassent exactement ce que nous, on aurait fait, mais on ne les forme pas assez parce que c'est des gens qui viennent pas du même milieu que nous. Uh-huh des gens qui n'ont pas vécu dans le même environnement que nous, donc qui savent pas. Des mhm. fois, elles veulent bien, mais elles ne savent pas. Voilà, c'est ce que euh, Ami disait d'ailleurs par, rapport au mode de vie. Voilà, donc je pense mhm. qu'il faut être patiente, il, faut, il, faut il faut prendre le temps de les former pour pouvoir arriver à un résultat. Mhm. Mais si tu veux changer de nounou comme moi, je fais tous les mois ou tous les deux mois, il y a un problème. Tu, tu, vas, tu vas pas trouver trouver, tu vas pas réussir à trouver quelqu'un qui va avoir le, le, niveau de Par exemple, nous, quand, quand, on cherche du travail et qu'on mhm. trouve un emploi, mhm. on a une formation. Des fois, on nous envoie dans un autre pays, on nous fait une formation de deux mhm. semaines ou intensive sur trois semaines pour qu'on puisse arriver à atteindre nos objectifs. Donc, je pense qu'on devrait faire pareil avec nos nounous. Mm. Mais aussi, l'autre aspect, c'est la motivation. Mm-hmm. Moi, je me lève, je vais travailler. Mon employeur me, me donne pas les, les, les, les, conditions que je veux. Bah, je travaille juste comme ça, quoi. Je fais, bon, je fais ça parce que je dois le faire, mais il n'y a pas de motivation. Mm. Oui. Alors, si tu as quelqu'un chez toi et que tu ne la mets pas dans de bonnes conditions pour travailler, je pense mm-hmm. qu'elle ne va pas être dans le bon Elle va pas faire le travail mm-hmm. comme tu veux qu'elle le fasse. Quelles seraient ces bonnes conditions, justement euh, c'est la rémunération mhm, d'abord, mhm. c'est la, respecter en tant qu'être humain, la mettre dans les mêmes conditions dans lesquelles nous on vit. Mhm. C'est-à-dire, euh, voilà, aujourd'hui, moi par exemple, c'était un point important pour moi, par exemple, qu'elles aient une télé qu'elles puissent au moins, si elles n'ont rien à faire, se mettre dans le salon et euh, bah, dans, leur petit, salon et mhm. regarder la télé quand elles en ont envie parce qu'elles ont leur vie aussi. il faut le respecter. Mhm. Être flexible aussi par rapport à leur emploi du temps. Mhm. Par exemple, moi, la mienne, elle est, elle est âgée, elle a une famille, elle a des petits-enfants et on est tombé d'accord. Des fois, c'est pas du tout évident, mais quand elle a des courses à faire, même dans la journée, de je la laisse. Des fois, c'est vrai qu'on se prend entre guillemets un peu la tête parce que ça, ça, ça empiète un peu sur mon emploi du temps, mais essayer de, la comprendre et de la respecter en tant qu'être humain qui a, les mêmes besoins que nous, mm-hmm. qui a une famille aussi, qui a, mm-hmm. qui a voilà. Mhm. Et puis voilà, après, euh, ça, ça passe normalement. C'est vrai que la question de la motivation, quelle, autre sorte de motivation J'avais juste une petite anecdote. Une fois, je discutais avec une collègue mhm. qui me dit Oui, ma nounou, euh, elle veut me lâcher. Le, C'était le, 4 avril, je crois. Elle me dit qu'elle a un baptême. Mhm. Je lui dis Mais le 4 avril, c'est férié oui. Elle dit Oui, mais elle doit travailler férié. Donc, qui ah. a décrété que les nounous <laughs> devaient travailler férié Et qui ne l'a pas fait d'ailleurs. qui, a décrété qu'elle ne devrait pas aussi, euh, qu'elle devrait, en fait. C'est toujours le problème de ce manque de ah oui, euh, on évolue dans un, on évolue avec nos nounous de, manière très informelle. Mhm. Et effectivement, si on se formalise, euh, la nounou ne devrait pas travailler Alors, les jours. Pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y a pas de cadre. D'accord. On passe un entretien avec cette personne. Euh, est-ce que, est-ce ah, que pendant l'entretien, il serait pas possible de créer un cadre justement, parce que il faut comprendre aussi les yai qui, qui, qui, se plaignent parce que la nounou elle travaille pas le le jour férié parce que ce jour férié là aussi c'est son jour je veux dire, euh, l'AIA, elle n'a que, que, par exemple, euh, le 4 avril, supposons, pour pouvoir se reposer ah, la nounou, de a le, elle a que le 4 avril pour se reposer. La nounou, c'est une personne comme nous, qui travaille comme nous, on travaille. Mhm. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai un baptême, je viens, je dis à mon patron, demain, je viens pas parce que j'ai un baptême, je fais ma demande de permission. Oui. Mais si la nounou me le fait, automatiquement, je... Mais par contre, les fiches de poste et les, job descriptions ne sont pas forcément pareilles. raison, peut-être pour laquelle il faut définir ça dès le départ. Exactement. Pour moi, c'est des sujets à discussion. Voilà, c'est des est-ce qu'on en parle des conditions de travail ou bien on est sur le fait accompli comme hmm. ça on se dit non, tu ne devais pas t'absenter, c'était pas prévu. Euh, pour moi, on devrait en parler. Pour moi, on devrait en parler euh, à la base. Mhm. C'est-à-dire que dès le début, mais ça, ça vient avec l'expérience. Mhm. Moi, vraiment, personnellement, quand maintenant je parle avec, euh, avec celle que je recrutais, je lui dis je veux ça, je veux ça, je veux ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, le téléphone toute la journée, je ne veux pas. Mais alors qu'au début, il y a des points qui n'étaient pas peut-être importants pour moi, mhm. mais on se rend compte qu'avec l'expérience, il y a des choses qu'on. ne. en tout cas, on sait ce qu'on ne veut pas et on le fait comprendre à la personne. Si mhm. ça l'arrange, c'est bon, mhm. elle reste. Si ça l'arrange pas, c'est pas grave. Mais au moins, vous tombez d'accord dès, euh, dès, le début. Mhm. D'accord. On va avoir au téléphone une autre nounou qui va nous donner son avis par rapport à ses conditions de travail, son expérience dans ce métier. On l'écoute après ce son de Wyclef. C'est My Girl sur Vibe Radio. Horns, please. Ladies and carnival man. should have kept y'all waiting so long. I know you miss me. Well, alright then. Let's go. My girl, we've been through ups and downs. The queen of my heart, the one with the crown. My girl. When the clouds get gray, she sent me an emoji with a smiley face. Sam Simo, who got the keys to my beamer like my brother Beanie Man in the middle of the summer. Slow wine like a dancehall queen that you're making me feel forever 17. You got the personality I like. féminine, 100% féminine sur Vibe Radio. 35 minutes, toujours en compagnie de Seinabo, de Rabia, <laughs> de Maguette. Ce sont les Yai. elles font partie de cette communauté euh, qui a été créée sur euh, Facebook il y a quelques années. Combien d'années déjà, les Yai euh, Bientôt trois ans. Bientôt trois ans, voilà. <laughs> Presque 3000 membres, toutes des mamans, des tatas aussi. Des tatas, des grands-mères. Des grands-mères. même, ma ah. mère, elle est dans le groupe ah. Vous <laughs> tu caché ça. Non, on en a juste pas parlé, mais elle est dans le groupe. Très bien. Alors, on a au téléphone une nounou, une autre nounou. Elle s'appelle Keita et vient nous parler de son expérience. Allô Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Ma. Bonjour, Ma. Ça va bien Ça va <laughs> Ça va. ma journaliste, ah. <laughs> question. Voilà, voilà, on t'écoute, Vas-y. Alors, ma, nous un peu sa expérience. Depuis quand lan la neex ci bi, lan nga changer, nga sa relation ak ak yooyu wax ñu tuuti. depuis euh, ma commencé liggéey nunu bi maa ngi am 25 ans. waaw mm. depuis 25 ans maa ngi liggéey nunu daal. Mm-hmm. waaw. et aujourd'hui elle a quel âge. Euh? maa ngi am 55 ans. waaw waaw ah, très bien donc depuis 30 ans alors. 30 ans oui waaw ok. c'est vraiment liggéey nunu nekk na loo xam ne daf ma neex rek. Mm-hmm. te dama bëgg xale daal. Mm-hmm. parce que man ci sama dund mun naa ne xale yi ñoo may dundal. dëgg la waaw c'est important. boo amee amour, xalé rek am nga lépp. Mhm. waaw xale d'accord d'accord na. <laughs> et et comment se passent les relations avec ton ton ta patronne ton employeur. bien. ça se passe bien. ça se passe bien. vous vous comprenez vous entendez bien. bien très bien même. <laughs> maa tey boo amoon lu négatif loo ñuy wax ci sa employeur lan lay doon donne. xam ne vraiment bëggoon nga mu changer. voilà tout à fait. maa ngi lay cokkaas. <laughs> ma ni loo xam ni daal soo sañoon sa sa patron du ko defati daal loo xam ne mu ngi koy def te neexu la. <laughs> ya ya di fayoos. <laughs> dama bàyyi la ah. xale yi rek. mu noppi ah bàyyi la nga yor leen. dala bàyyi nga def sa liggéey. ma def sama liggéey ak sama doom yi rek. loolu naa léegi xam nga fi mu nii Euh, jamono bi ñu toll nii dafa xaw a doy waar xam nga jeune maman yi dañuy am ay difficultés yu bari. Mhm. ndax xale yi xëy na des fois ñu ñëw sa kër mais du ñu def exactement yow li nga li nga soxla ci ñoom yow mhm. ñooñu lan nga leen di conseiller ah. autant autant yaay yi ak ah, nunu yi nga xam ne ñoo bëgg a liggéey. allo allo waaw ñu ngi lay dégg. ma ne xam nga loo gis rek muñ la. Mhm. muñ. allo. allo waaw waaw on t'écoute. li ngay def te nga bëgg ko dang si muñ. waaw. boo gisee man li ma leen di yedd rek ñu mhm. muñ rek mhm. après début bi day métti mais après boo demee ba muñ rek di nga gis conséquence di nga gis conséquence waaw mhm. di nga gis bànneex bi après daal ndax nit xëyul rek munoo commencer dara lu mu neex il faut mu métti lu dara neex day métti Et euh, moi, ça me fait penser que c'est vrai. Est-ce qu'on a suffisamment de patience Je veux dire, l'employeur est-ce qu'elle a suffisamment de patience Est-ce que la nounou paraît a suffisamment de patience parce que c'est important deux personnes, pour qu'elles s'entendent, il faut bien qu'elles aient quand même un temps d'adaptation. Est-ce qu'on mhm. leur laisse souvent le temps, effectivement, de montrer de quoi elles sont capables Est-ce qu'on se mhm. donne le temps d'être patiente avec elles Ma. Mhm. Madenga. je vous pose la question à vous, en fait, euh, déjà, avant. Moi, ce que je me dis, c'est la, la, relation qu'on doit avoir avec cette personne qui s'occupe de nos enfants, qui mhm. sont les, êtres les plus chers au monde pour mhm. nous, mhm. c'est une relation qui doit être basée sur le compromis. Parce que même un mari et une femme se prennent la tête de temps en temps. Mais euh, comme on dit, il faut que comprendre sa Bon, voilà. Après, euh, pour moi, quand qu'on arrive vraiment à avoir, euh, si c'est la bonne foi et la bonne volonté qui peuvent nous pousser justement à, à, à, à se comprendre et à, à se supporter, mhm. disons, en sachant, en, en, acceptant les défauts. Oui, De, voilà, de chaque côté, hein, parce que nous, on a les défauts. Bien sûr. Et mhm. elles aussi, elles en ont. Mais comme j'ai dit, à la base, c'est qu'on sache que la bonne foi, elle est là, les, bons sentiments sont là et la bonne volonté. Mhm. Quand il y a ça. Euh, on va demander à Ma quels sont les défauts de son employeur par exemple. <laughs> Ma, quel, quel, est le défaut de, ton employeur, de ta, de ta patronne Son défaut Oui, son défaut. Et après, tu nous diras sa qualité. Bien sûr. Bien sûr. En, tant, en tant que patronne. Hein. Ah, en défaut, bah, elle aime trop m'ennuyer, quoi. Oh. <laughs> elle, elle ma des fois des fois ñun ñun ñun mais duñu bëgg ku wax suñu doom lu par mhm. exemple man damay bëgg naa ku ma jàppale doom ñu am éducation bu mais su ma par exemple fekk nunu bi mu angale leen des fois ma xaw a français. Mhm. Mhm. est-ce que yow sa patron dina def dina def yooyu non non non mm, parce que

mais c'est pas parce que je le fait pour méchant. Oui, mm-hmm. de toute façon, on dit qu'un enfant est l'enfant de tout le monde. Hein. C'est ce qu'on dit en Afrique. Mm-hmm. dafa métti kay mm-hmm. dafa métti boo xam ne boo munul muñ rek surtout xale léegi di xam nga ñaangal sama kanam bi noonu pour ne leen def arrêté automatiquement wala ma wax leen eh. nga xam ne li ñu gën a bëgg ma ne leen soo leen deful duma ma leen ko jox wallaay bébé dafa bëgg participer si émission bi y a un bébé qui qui parle là oui ma <laughs> quel âge il a quel quel âge hein? quel âge il a alors le, cet enfant qu'on entend un, un an et quatre mois alors ça, ça se passe bien avec lui oui <laughs> et, euh, et depuis quand tu es tu es là-bas depuis ça je rentre dans mon cinquième année. Hein. Ah, oui, c'est vrai que ça fait longtemps. Mais donc, ça veut dire tu l'as vu naître en fait cet enfant. Bien. Oui. Allô? Oui. Bébé Bobo di ça quand kanam le judo en fait. Waouh. Mhm. Et mhm. ak Magambi, Magambi, bi. Mhm. taawam bi bu ma ñëwee bébé là. ngi am un an yooyu presque mais sa patronne bobu amna chance de. <laughs> est-ce que après duñu gissé ci si perte ma nga wax ma ñaata lay fay ma triplé ko récupérer la. non bobu amul fay danga ko naan yow yay choisir choisir joxal sa joxal sa lek rek <laughs> comme ça ma débauché là. Hein. <laughs> voilà je pense que on on on va on va piquer les nounous de certaines personnes. Ah euh, aujourd'hui on on, est tombé on a eu la chance de très très bonnes. Merci beaucoup Makeita. Merci ma merci ma au revoir. à très bientôt. Il est 11h43 minutes. On va en profiter tout à l'heure, mm-hmm. après un peu de son, pour parler cette fois-ci des, des, euh, solutions, hein, des solutions, des possibles solutions pour. Euh, tout à l'heure, d'ailleurs, on l'a envisagé. Oui, c'est Nabou. Juste, en fait, je pense une intervention qui mérite d'être dite. Oui. Euh, une, de nos membres qui est en train de commenter sur Facebook, oui. dit que finalement aussi, il ne faut pas euh, raisonner que entreprise parce que il y a, des nounous qu'on met dans d'excellentes conditions et qui mhm. finalement on n'a pas ce retour là en fait en termes de qui nous respectent pas ou qui veulent même être une rivale dans notre propre maison. Mhm. Donc il y a vraiment beaucoup de situations. Il n'est pas non plus question d'uniformiser et de généraliser. Mhm. Tout à fait. D'ailleurs on va revenir sur quelques-uns des commentaires parce que c'est vrai que beaucoup de femmes finalement au lieu de se plaindre ont, euh, nous ont euh, proposé des solutions par rapport à comment est-ce qu'on peut euh, avoir les meilleurs nounous possibles mm. et parce que c'est vraiment un problème. On va en parler après un peu de son. On va écouter Miss Eben, le titre Gold Cage sur Vibe Radio. Vibe Radio. Vibe Radio. Vibe Radio. Vibe Radio. Vibe Radio. Vibe Radio.

et 47 minutes sur Vibe Radio dans Ladies Vibe. Nous sommes en compagnie des Yai. Les Yai ont pris le contrôle de <laughs> Ladies Vibe aujourd'hui. On parle de la nounou. On a d'ailleurs eu au téléphone une autre nounou qui s'appelle Ma Keita. Nounou depuis 30 ans aussi, pareil. un peu mm. de la même façon. Euh, qu'on va débaucher. Qu'on va débaucher <laughs> certainement. Hein. <laughs> les places des nounous sont, sont menacées, ou plutôt les, mamans sont menacées, parce que c'est vrai que euh, finalement, trouver la nounou, c'est encore plus difficile que trouver un bon mari. Hein. Je sais pas hein, comment. Mais euh, en plus, le bon mari, euh, la nounou, tu peux pas la partager. Le, mari parfois, la nounou non. <laughs> <laughs> c'est encore plus difficile. qu'il donc faut. <laughs> je pense que certaines ne sont pas d'accord. C'est ça que j'ai dit parfois. C'est dit parfois. Alors, donc cette personne-là, euh, tout à l'heure, elles nous ont un peu dit euh, quel, est leur ressenti par rapport à ce travail. Mm. Et euh, on comprend que si elles sont restées autant d'années à ce métier de nounou, qui est quand même difficile, c'est d'abord l'amour. L'amour, des enfants, l'amour du travail aussi, la, patience aussi, la, vocation, savoir euh, se mettre à la place de l'autre, savoir voilà avoir pitié de son patron, mm. euh, avoir pitié des enfants aussi qui ne mm. sont, qui n'ont rien fait d'ailleurs. Ils, ils, ont juste besoin de quelqu'un qui s'occupe d'eux quand maman ne peut pas de, et voilà. la bienveillance. Et, voilà, de bienveillance. Et, maintenant, euh, on a posé la question au YAI donc sur le, dans le groupe qui ont donné beaucoup de solutions. Mm. Et je trouve que c'est quand même bien parce que du coup, ça montre qu'on n'est plus forcément que dans la plainte. On se rend bien compte que. Mhm. Il est possible qu'on change souvent de nous, peut-être parce que c'est de notre faute finalement, peut-être qu'on ne sait pas les choisir. Donc comment faire en sorte de, de, de, nous donner les moyens de, de trouver les bonnes personnes Alors quelques commentaires sur, euh, sur la page Facebook. Euh, par exemple, on a euh, alors Fatouba mhm. qui dit qu'elle a tenté alors sa première expérience au Burkina Faso avec une phase pilote de deux ans. alors attends je ne comprends pas très bien. Euh, mais en, fait, oui, elle, dit dit qu'effectivement, il y a une, toute une formation effectivement qu'on met en place, euh, qu'on met, en place là-bas et que ça marche plutôt bien. Il y a aussi, euh, alors, Fatouba qui dit après le niveau de recrutement, quatrième, troisième, a vraiment limité la demande. C'est vrai que le niveau de recrutement, comment on recrute les nounous Est-ce qu'on se base souvent sur le, niveau d'études ou pas que ah, c'est toujours un plus. Mais bon, après, euh, si elle n'est pas instruite, c'est pas forcément moi. Franchement, je c'est pas un critère indispensable. Euh, euh, pour, non, pour, toi, non. parce que tout à l'heure, il y a une, IAI qui a dit que sa nounou n'arrive pas à s'occuper de, l'enfant, de, ses devoirs, parce que peut-être qu'elle n'a pas fait d'études aussi. Est-ce que c'est pas quand même un critère important non, après, euh, je pense qu'en fait, comme, comme disait Magat, il faut qu'on fasse cette autocritique-là et qu'on euh, qu'on arrête de chercher des, des nous, en fait. Mhm. Euh, il faut juste fixer un certain nombre de critères qui sont essentiels et des choses sur lesquelles on peut, on, peut ne pas déroger. On ne négocie pas si c'est de la propreté, si c'est du savoir-vivre, mhm. etc. Chacune. Mm-hmm. à, son, mm, à son, comment dire, son cadre de critères. Et une fois qu'on a posé ça, effectivement, d'avoir quelqu'un qui a, qui a un niveau scolaire, euh, euh, c'est un plus. Euh, d'avoir quelqu'un qui, qui est doué en, cuisine, qui va être proactive peut-être pour, être force de proposition, c'est un plus. Mm-hmm. Mais vraiment, Oh, de la même manière, euh, mhm. il faut juste le voir euh, par rapport à nous. Mhm. On n'est pas parfaite aussi, donc mhm. il hein, donc faut pas vraiment chercher la nounou. Alors, il y a, y a Mustafa Mbeng sur la page qui dit que pourquoi pas une école de formation Bien de nounou, sûr puéricultrice même, parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, agréée avec un diplôme d'État en poche, dans un premier temps basé sur un modèle des, centres de formation en coiffure, restauration. Voilà, que ce même genre, oui, les de exigences, formation accélérée comme ça. Les exigences, euh, nos exigences évoluent par mhm. rapport justement à notre, euh, notre société qui est aussi exigeante euh, mhm. aujourd'hui. Hein. Nous, quand on travaille, on nous donne des exigences de performance et mhm. effectivement, ça nous laisse beaucoup moins de temps pour s'occuper vraiment de certains nombre de choses. Donc, de cette même manière-là, je pense que c'est très important. Oui. Oui, je pense que c'est important de définir un cadre mm. où il y aura cet aspect de, formation avec peut-être certains critères euh, qui, sont, qui sont demandés, parce qu'il y a, y a, des yai qui veulent avoir une nounou qui, qui, qui, a, qui a un certain background, qui puisse aider les enfants à faire les exercices ou tout simplement qui puisse s'exprimer en français avec les enfants. Bon, je, je, dis des choses comme ça, mais tous, tout ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra essayer de. Il, il y aura des changements. Par exemple, si on existe plus on a des exigences, oui. je pense que plus on devra casquer. Il oui, faudra payer plus mhm. parce que si on veut avoir quelqu'un qui puisse faire une bonne de la bonne cuisine, qui puisse parler français, qui mhm. puisse il faut quelqu'un qui ait un minimum d'expérience, un minimum de formation. Donc, il faudra la payer évidemment plus cher. Mhm. Et aussi, il faut il faut, il faut aussi qu'on puisse les motiver mhm. à, aimer ce qu'elles font, mhm. à, à, ne pas, à, ne pas se considérer comme... Euh, euh, je ne sais pas quel terme utiliser, marginalisée ou oui, oui. Mhm. marginalisées, mais il faut qu'on il faut qu'elles fassent partie en fait de, de, de, de la maison. D'accord. Oui. Oui. On, a oh, oh, euh, une, auditrice qui une dernière auditrice quand qu'on va prendre, elle s'appelle Madame sar elle fait partie du groupe des Yai. Allô. Oui. Allô. Allô, allô, allô, allô. Bon, pense qu'on l'a perdu peut-être. Hein. Bon, on l'a perdu. <laughs> Il est presque midi et bientôt dans 7 minutes, l'émission sera bientôt finie. Oui, c'est Inabo. Mais justement, par rapport à ce que disait Magat, c'est que euh, il y a Berry qui dit euh, effectivement, on peut pas. Euh, elles ont quand même un environnement, elles ont un background. Il faut à un moment donné aussi s'intéresser à ces personnes-là, mhm. Mhm. savoir quel est leur vécu et justement euh, chercher à les motiver et euh, chercher à les motiver et les aider à monter en compétence. Mhm. et, si cette personne-là, comme disait Ami tout à l'heure, n'a jamais vu en fait des toilettes, comment dire euh, une chaise, anglaise, euh, il euh, il faut pas s'étonner qu'elle ne sache pas comment le nettoyer parce que peut-être qu'elle, elle s'est arrêtée à, aux toilettes turques. Donc, il y a vraiment un certain nombre de choses sur lesquelles il faut aussi que nous, les, les, les, mamans, les yaïs, on se remette en question. <laughs> Alors, on va avoir au téléphone Aïssatou. Allô Allô, oui Oui, bonjour Issa et tout, ça va Bonjour, euh, ça va, ça va, merci beaucoup. On t'écoute. Euh, alors, moi, j'ai appelé parce que euh, ça m'intéresse beaucoup votre sujet. Mhm. Bon, il y a quelques temps, j'ai vécu une mauvaise expérience par rapport au, nounou. J'avais même partagé ça sur dans triail. Oui. Alors, j'avais surpris ma nounou en train de taper mon fils. Mm qui m'avait vraiment choquée parce que, bon, moi, franchement, je ne m'étais jamais imaginé qu'elle euh, qu'elle faisait. Et donc, euh, c'est pour dire que, bon, c'est vrai que des fois, nous, on, ne prend pas assez de temps pour, euh, pour regarder les nounous, comme, comment ils font avec nos enfants. C'est mhm. vrai que parce qu'on n'a pas le temps d'être tout le temps à la maison et tout ça. Mhm. Mais je pense que les samedis et les dimanches, comme Aïsata qui vient de raccrocher tout à l'heure a dit, mhm. il faut quand même qu'on prenne le temps de, de, de de s'impliquer. Voilà, exactement, de s'impliquer euh, le maximum possible. Parce que bon, <laughs> elle m'a un peu touchée quand même quand, elle disait qu'elle, euh, le samedi ou le dimanche, c'est elle-même qui, euh, donnait le bain à son fils, c'est que moi, <laughs> je ne sais pas. oui. Et bon. Moi, j'aimerais savoir par rapport à la, la, mésaventure que tu as eue avec la nounou, est-ce que vous, vous pensez, les filles, il y a moyen de savoir, de détecter ce genre de choses la part de la nounou, de savoir que c'est une personne qui peut, par exemple, maltraiter notre enfant Est-ce qu'il y aurait moyen, lors d'un entretien, de savoir ça Est-ce qu'on se pose même peut-être pas mais moi, par la question, par rapport à mon expérience personnelle C'est justement ça le problème. C'est justement ça le problème. Moi, franchement, je ne m'étais jamais imaginé que qu'elle le faisait. Donc, c'était un choc quand, quand, je l'ai vu en train de faire ça. Oui. Bon, après, il y a ma belle-sœur et euh, les, euh, les gens avec qui j'habite qui m'ont dit que c'était pas la première fois, que, mhm. ça faisait longtemps que je Faisait. franchement, mhm. moi, euh, c'était vraiment une grande surprise et un mhm. choc. Et là, j'ai eu une autre. Et bon, j'essaie un peu de de mieux la, la regarder mhm. avec, euh, avec mon fils et tout ça. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile parce que quand on est avec l'enfant, elle essaie de faire euh, la gentille et tout ça. Oui. Mhm. Et donc, on sait pas comment s'y prendre en fait. On sait pas comment on doit faire pour euh, savoir comment elle vit quotidiennement avec l'enfant en fait. D'accord. Vous voyez un mhm. peu donc moi c'est vraiment en fait là, ce que ce que ce que maintenant je fais j'essaie euh, le soir quand elle est dans la jambe avec euh, euh, avec, avec mon fils, mhm. j'essaie de marcher doucement en fait pour, les écouter <laughs> ou bien essayer de la Tu fais la police un tout petit peu en fait finalement. Exactement parce que pour moi c'est la seule solution. Oui. Et bon dire au Yai que comme a dit je sais pas qui a dit ça tout à l'heure en fait, les nounous ne sont pas là pour tout faire. Oui, sont pas là pour tout faire. C'est vrai que des fois, elles sont débordées. Et bon, il faut dire aussi que nos enfants ne sont pas tout le temps faciles à, mhm, mhm, à cerner et tout ça. Même, même, même moi, pour le nous. Mien, <laughs> voilà, moi, le mien, il est vraiment trop, trop, trop terrible. Uh-huh. Bon, je peux permettre à la nounou, des fois, de, de, de crier un peu sur lui, genre, pour qu'il euh, qu'il ait peur. Mhm. Mais taper, vraiment, c'est, non. Mhm. Bon, des fois, je peux les comprendre, mais bon, moi, la manière avec laquelle j'avais vu la taper mon fils, ça, m'a vraiment oh choqué. Mhm. Voilà, une petite tape, c'est pas, c'est pas grave. Mais quand c'est, vraiment méchant, c'est, c'est, là, ça devient autre chose. En tout cas, d'où l'idée donc euh, que, que, beaucoup de mamans ont suggéré de créer un cadre pour professionnaliser ce métier former ces personnes mais, parce que ce n'est pas. Est-ce que vous savez qu'il y a maintenant beaucoup de mamans et de papas qui installent des web, des, vidéos de oh surveillance <laughs> et, c'est bah très très sérieux à Dakar, non, à Dakar, et de temps en temps hein. elles sont au bureau, elles sont au bureau et elles regardent ce qui se passe à la maison. Merci Aïda. Je pense que c'est qu'il faut aussi être à l'écoute de nos enfants. Vous, et je fais un grand coucou à, mon ami Rabia qui est là-bas. merci à toi. Bisous, bisous. <laughs> voilà, bah, malheureusement, bah, l'émission est terminée. Voilà, on a parlé C'était très, très intéressant. C'est très intéressant. On a un peu parlé de nos, préoccupations, quelques solutions. Et euh, voilà, on, on reste vigilante. Hein le choix de la nounou, vraiment l'entretien d'embauche. Pour le moment, il n'y a pas encore de cadre légal pour ça, mais donc on peut que se fier à nous et essayer d'être un tout petit peu en se basant sur nos expériences et essayer d'être un petit peu euh, vigilante par rapport à ça. Merci beaucoup Maguette d'être passée nous voir. Merci à vous. Merci c'est beaucoup. Merci, merci merci très bientôt pour un autre jeudi avec les Yai. Merci aux Yai pour votre participation. On se quitte avec ce titre, Ami Bamba. Ça s'appelle Ma Bonne <laughs> sur Vibe Radio. Ciao.